après la cérémonie, je pense avec la coordination du professeur K, les livres, les cartons seront acheminés donc, au niveau des différentes bibliothèques de la commune de KMR. Encore une fois, je vous remercie et vous souhaite plein succès. Que Dieu vous garde, Dieu vous protège. Je compte sur vous et excellente session pour cette révision et pour le baccalauréat. Merci beaucoup. Merci DG. Euh, je m'en vais remettre la parole euh, à l'intendant du lycée qui va placer juste un mot au nom du proviseur du lycée. Bonjour, Monsieur Ousmane Sissé, directeur euh, des mines. Bonjour, Monsieur Diouf chers invités, chers élèves, je voudrais juste vous rappeler que j'ai été pris au dépourvu pour venir représenter le proviseur. Parce que nous, on s'attendait à venir presque vers 10h, 11h, mais on nous a dit qu'il faut se présenter avant le début de, la cérémonie pour recevoir les, les manuels. Je voudrais en votre nom, au nom du personnel du lycée, au nom du proviseur, remercier M. Sissé pour cet acte. Mais aussi, vous dire que ça fait des années que nous nous battons pour avoir cette assemblée où on va réunir par exemple des d'éminents pédagogues comme M. Diouf pour vous parler, pour vous préparer à l'examen. Mais cette année, avec la complicité de M. Ousmane Sissé, qu'on doit remercier à notre part. Et je voudrais que vous tapez les mains pour le remercier de cette façon. Parce que vous ne pouvez, vous ne pouvez, vous pouvez pas le remercier chacun par exemple ici, mais la seule façon de le remercier, c'est au moins de lui dire d'approuver ce qu'il a fait pour vous. Et pour ça, vraiment, il faut battre les mains pour le faire. Je voudrais aussi remercier M. Diouf de sa présence. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très sollicité en ces moments. Et je vous invite à bien l'écouter, à prendre votre bic, à bien écrire, parce qu'en fait, combien de fois il est passé quelque part et, nous, et les gens ont eu de très bons résultats en philosophie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment profiter de lui. Monsieur Diouf, nous vous souhaitons la bienvenue. Hein? nous vous souhaitons la bienvenue à, en terre québécoise. Nous, nous prions aussi pour vous que les connaissances que vous allez véhiculer à nos élèves soient bien reçues. Nous prions vraiment pour ça, pour cette réussite. Donc, euh, sans, sans plus tarder, sans m'apesantir encore sur d'autres détails, je préfère vraiment remettre la parole à M. K mais aussi vous dire vraiment, je voudrais juste vous dire que nous sommes très contents de vous retrouver chez nous. Et aussi dire à M. Sissé que vraiment nous sommes très contents de ce que vous êtes en train de faire pour Kébémer. Vraiment, on vous remercie, on vous remercie tout le monde. Mais les élèves, il faut bien, écouter ce qu'on va, vous dire. Prenez note et essayez d'appliquer ce qu'on vous dira pendant le baccalauréat. Je vous encourage. Merci beaucoup, monsieur. Donc, euh, je m'en vais. On, va, on peut passer à, la cérémonie de, remise symbolique euh, du don de livres, euh, n'est-ce pas Alors donc, euh, merci euh, pour ce don. Je rappelle que là, c'est juste un échantillon. Donc le reste, tous les livres ne peuvent pas venir ici. Donc le reste est au niveau de chez, lui. Donc euh, après, on va trouver le moyen pour acheminer ça au niveau de la bibliothèque du lycée. Donc je crois que nous allons maintenant passer la parole au professeur, l'éminent professeur de philosophie, M. Songue Peut-être que, je n'ai pas, tous les éléments pour le présenter, mais déjà vous le connaissez, de par euh, la pertinence donc, de ses interventions, la pertinence de son discours, et également, c'est un prof très expérimenté, très expérimenté, qui est venu partager avec vous sa connaissance. Donc, M. Songojou, vous avez la parole. Nous vous remercions à tous. Euh, euh, les élèves d'avoir répondu euh, massivement à l'appel. Remercier mon ami et frère M. Sissé, euh, remercier M. K également, accepter les mots de bienvenue et le remercier pour ça de l'intendant lycée et de tous les gens qui sont autour de cette table-là. saluer également quelqu'un qui n'est pas là, mais pour moi qui est là, qui est le professeur Laman Bay, qui est mon ami et mon frère, qui m'a dit tu vas chez moi, et donc, en allant chez moi, tu me rendras le petit salut, je lui rends le petit salut d'où est-ce qu'il se trouve. Et sachez qu'il est là, ne serait-ce que par la pensée avec nous pour nous accompagner euh, dans ce travail-là. Euh, maintenant, à mes chers élèves, je vous demande d'être attentifs pour que nous euh, revenions sur les différentes articulations de votre programme et plus ou moins essayer de parachever ce que déjà mes brillants collègues ont installé en vous. Parce que vous savez très bien qu'en pédagogie, on nous dit clairement que lorsqu'on est à 4 ou à 5 jours d'un examen, on n'est plus en phase d'acquisition, mais on est en phase de consolidation. Hein? Euh, c'est vrai que je suis un peu fatigué, c'est très bien. J'ai dû renvoyer tous mes cours du matin à l'après-midi, c'est pourquoi je vous ai torturé en vous faisant <laughs> vers à 9h pour que je puisse terminer et aller voir mes gosses une dernière fois avant qu'ils ne se rendent à l'examen jeudi. Mais quand je suis en face de vous, vous le savez très bien, vous êtes naturellement ma drogue. Quand je vous vois, j'ai oublié toute ma fatigue et toute ma peine. Et donc, vous allez. Euh, voilà. Et c'est pourquoi, comme je dis toujours, j'en vois qui ont des, qui ont des cahiers, euh, qui ont des bics. Euh, je vous demande de mettre de côté les cahiers et les bics. Hein, parce que, comme je dis, on n'est pas en phase d'acquisition, mais en phase de consolidation. D'accord et donc vous laissez les cahiers, vous laissez les bics. Et on va prier ensemble pour que par la grâce, mais également par la grâce de quelqu'un que je commence toujours par remercier avant de commencer, c'est mon vénérable maître Cheikh Hamadou Bamba. Je lui, demande. Donc je lui tends les mains et lui demande de me donner la force euh, pour que les voeux de tout le monde soient comblés et que vous également, vous seriez absolument prêt euh, pour euh, le 29 juillet à affronter d'abord l'épreuve de philosophie, à vous en tirer avec des 14, des 15, des 16 et des 17, et après euh, être dans de bonnes dispositions pour avoir non pas seulement le bac, mais avoir la mention. Maintenant, la première condition pour philosopher, vous le savez très bien, c'est d'être calme, d'arrêter de faire du bruit pour que nous puissions travailler. Tant qu'il y en a un seul qui parle, qui se lève, qui gesticule, je préfère déposer le micro, attendre d'obtenir le silence dont nous avons absolument besoin, mais pour qu'on puisse placer un discours philosophique. Et donc, je vous ai dit, je vous demande de me prêter vos oreilles, oui, mais votre cœur surtout et votre esprit, pour que je puisse écrire dans vos têtes de façon indélébile et que le 29, il suffira de fermer les yeux et de nous revoir en face de vous et d'être capable d'affronter tous les sujets. Maintenant, on va ensemble y aller pas à pas. D'abord, en ce qui concerne. Donc, vous avez quatre domaines, vous le savez très bien. Le domaine numéro un qui est articulé à la réflexion philosophique. Merci. Le domaine numéro deux qui prend en charge la question euh, de la vie sociale. Le domaine numéro trois qui est articulé à la problématique de l'épistémologie, mais je précise, que le domaine numéro 3 qui parle de l'épistémologie, nous allons l'intégrer dans nos développements au moment où nous parlerons de philosophie et de sciences. Et enfin, le dernier domaine qui réfléchit sur l'art, et vous le savez très bien, lorsque la philosophie réfléchit sur l'art, ça s'appelle simplement de l'esthétique. Donc ce que nous allons faire, c'est y aller lentement, j'ai dit, et au niveau de chaque domaine, revoir les outils conceptuels nécessaires pour vous permettre de consolider et de mieux vous réapproprier euh, ce qui est déjà confortablement installé intellectuellement parlant en vous. D'abord au niveau du premier domaine. Comme son nom l'indique, il s'intitule La réflexion philosophique et on vous demande de répondre à une question, celle à laquelle vous avez répondu tout au long de ce domaine, mais c'est la question qu'est-ce que la philosophie parce que notez que même lorsque vous êtes mis à un travail de comparaison entre la philosophie et des formes de savoir telles que les mythes, telles que la religion, telles que la science. C'est bon Et donc, je disais que lorsque même vous êtes soumis à un travail de comparaison entre la philosophie et des formes de savoir, telles que le mythe, telles que la magie, telles que la science, telles que la religion, la centralité était au niveau de la philosophie. Parce que dans tout ce travail de comparaison, il s'agissait de montrer ce qui fait la spécificité de la philosophie et par conséquent, ce qui permet de tracer la ligne de démarcation nette qui sépare cette philosophie-là des autres modes de connaissance. Je n'ai pas besoin de revenir dans les détails parce que vous savez très bien que lorsque vous vous êtes posé la question qu'est-ce que la philosophie, la conclusion à laquelle vous êtes parvenu a consisté à montrer quoi Que la première particularité de la philosophie, c'est qu'à l'opposé des autres formes de savoir, elle est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle. Et lorsque vous êtes arrivé à cette conclusion, que la philosophie, elle est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle, c'était une manière de montrer qu'on ne pouvait pas assigner à la philosophie une définition qui aurait une validité universelle et une définition qui ferait l'unanimité. Donc quand mes amis, vous êtes arrivés à cette conclusion, que la philosophie ne peut recevoir de définition unanime sur laquelle tout le monde est d'accord, universelle et qui serait valable partout, vous avez invoqué mille raisons mais parmi ces nombreuses raisons faisant qu'on ne peut pas dire de façon rigoureuse qu'est-ce que la philosophie, nous en avons retenu ensemble trois. Donc trois raisons essentielles faisant qu'on ne puisse assigner à la philosophie une définition rigoureuse. La première raison, elle est liée au fait que, contrairement donc aux autres disciplines, la philosophie, elle, si elle est un discours, elle est un discours total. Si elle est une pensée, elle est une pensée de la totalité. Ce qui signifie, dans tous les cas, que la philosophie, dans son jaillissement, elle est une tentative de compréhension, mais de compréhension de tous les domaines, de tous les aspects et de toutes les dimensions de l'existence. Et vous comprendrez donc qu'à partir du moment où le discours philosophique, il tente d'embrasser tous les aspects de l'existence et ne laisse en dehors de lui-même aucun aspect du réel, la conclusion nécessaire, c'est que il est impossible de lui assigner limite, il est impossible de procéder à une clôturation de son champ, il est impossible de dire où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête. Parce que vous le savez très bien, même si Socrate vous le rappelle, dans toute idée de définition, il y a l'idée de clôturer, borner, délimiter, tracer des frontières, comme j'ai dit. Et donc, lorsqu'on nous pose la question, qu'est-ce que la philosophie On n'en attend ni plus ni moins que l'on exhiba où commence, où s'arrête la philosophie, quel est le champ de validité de cette même philosophie. Vous constatez que ce travail de définition ne pose aucune difficulté et que toutes les autres disciplines, en dehors bien sûr de la philosophie, se laissent aisément définir. Le professeur de biologie, le professeur d'histoire, le professeur de géographie ne prendront pas le temps que va pris votre professeur de philosophie pour répondre à la question qu'est-ce que la biologie, qu'est-ce que la géographie, qu'est-ce que les mathématiques ou qu'est-ce que l'histoire. Parce que dans chacun de ces cas-là, il se demandera, par exemple, quel est l'objet d'étude de l'histoire. Et si je n'ai pas oublié mes leçons de l'école primaire, il dira l'histoire est cette discipline qui a pour objet d'étude le passé des hommes. Et quand il aura dit que l'histoire est cette discipline qui a pour objet d'étude le passé des hommes, il aura borné, il aura clôturé, il aura délimité, il aura tracé les frontières de l'histoire qui n'a qu'un seul et unique objet d'étude qui lui appartient à propre et qui n'est que le passé des hommes. De la même manière, lorsque le professeur de géographie, de géographie physique disons, se posera la question qu'est-ce que la géophysique même travail mental, quel est l'objet d'étude de cette géographie physique et il dira, elle étudie la structure de l'écorce terrestre. En le disant également, il aura clôturé, délimité, tracé les frontières de cette discipline. Et vous avez compris pourquoi ce raisonnement que nous venons de faire n'est pas applicable à la philosophie. C'est que, contrairement à ces disciplines qui revendiquent donc chacune un objet d'étude spécifique, Première raison pour laquelle la philosophie est rigoureusement indéfinissable, c'est qu'elle n'a pas un, elle a plusieurs et même elle a une infinité d'objets Et par conséquent, on ne peut dire où est-ce qu'elle commence, on ne peut dire où est-ce qu'elle s'arrête. À cette première raison, l'absence d'objet d'étude spécifique, vous avez une deuxième raison qui est liée au fait que, comme le disait Emmanuel Kant, dans la réalité, lorsqu'on cherche à répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, on devrait se rendre compte que la philosophie, en fait, ne se conjugue pas au singulier, mais qu'elle se conjugue au pluriel. Une manière de montrer que dans la réalité, il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies, et conséquemment, nous n'aurons pas une, mais plusieurs tentatives de définition de la philosophie. Le troisième et dernier argument, en restant toujours chez Emmanuel Kant, en plus de l'absence d'objet d'étude propre, en plus de la pluralité euh, de ces systèmes, il dit l'argument le plus décisif, il est lié au fait que, contrairement à la science, vous êtes à deux ou trois jours de l'examen, la science qui est gouvernée par quoi Par le consensus. La science qui est gouvernée par quoi Par l'accord des esprits, des esprits compétents à l'opposé donc de cette science-là, la philosophie, vous le savez très bien, elle n'admet ni accord, ni unanimité, ni consensus, mais c'est un terrain de polémique, de contradiction, de querelle entre les systèmes, faisant que, comme dit Emmanuel Kant, en philosophie seulement, les systèmes se construisent, mais en se détruisant. Et quand il dit en philosophie, les systèmes se construisent, mais en se détruisant, une manière de montrer que chaque système se construit sur les ruines des systèmes qui l'ont précédé. La conséquence, c'est que les philosophes eux-mêmes, ils seront dans l'impossibilité de s'accorder sur ce qu'est la philosophie et chacun produira une définition, mais souvent contradictoire à celle des autres auteurs. Rappelez-vous la belle métaphore de ce même Emmanuel Kant. À la question d'un de ses débutants à quoi ressemble l'histoire de la ville de philosophie Vous vous souvenez qu'il répondait en disant Elle est-elle une sorte d'arène dans laquelle des gladiateurs se livrent à des duels meurtriers, mais il dit au terme desquels il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Et vous vous en souvenez, lorsque Emmanuel Kant, globalement, assimilait le champ de la philosophie à une sorte d'immense champ de bataille où s'affrontent des théories opposées, mais où il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. L'expression ni vainqueur ni vaincu signifie quoi Qu'il n'y a pas de bonne, qu'il n'y a pas de mauvaise définition, mais que chaque définition revêt un caractère de profonde personnalité. Une manière de montrer que chaque auteur définira la philosophie selon l'orientation de sa pensée, où chaque auteur, si vous préférez, préféré à la philosophie, mais selon sa propre vision du monde. La conséquence, nous aurons presque autant de philosophes que de tentatives de définition, mais il dit, et c'est très souvent des définitions contradictoires. Dans le champ de la philosophie, mille exemples. Mais pour m'appuyer sur les auteurs que vous manipulez le plus en terminale, par exemple Platon. À la question qu'est-ce que philosopher Vous vous souvenez que Platon répondait en disant. À la question qu'est-ce que philosopher Platon répondait en disant oui, que la philosophie est un apprentissage de la mort, au sens où on doit tuer le corps. Tuer le corps symboliquement signifie avoir une attitude de mépris à l'égard de ce corps-là, mais pour par le biais de son âme, se lever à la hauteur de la pensée, de la méditation et de la réflexion. Mais lorsque vous poserez la même question Qu'est-ce que philosophe a un auteur tel que Nietzsche Il répond clairement en disant Mais Platon doit être un marabout ou un prêtre égaré dans la philosophie, parce que pour lui, la philosophie ne consiste nullement à tourner le dos au corps, au monde et à ses plaisirs pour vivre dans la pensée. Il dit clairement Mais Platon, c'est l'un des plus grands menteurs de l'histoire des idées. Pourquoi c'est l'un des plus grands menteurs de l'histoire des idées Parce que Nietzsche dit Philosophe, ce n'est pas tuer le corps, philosophie ce n'est pas mépriser le monde et ses plaisirs. J'ouvre les guillemets philosopher, c'est adorer inconditionnellement la vie. Et quand tu dit « philosopher, c'est adorer inconditionnellement la vie. Ça veut dire célébrer la vie ou pour ainsi dire mordre dans la vie à pleines dents. Cela signifie simplement que pour lui, la philosophie ne consiste nullement à se détourner de ce monde, mais elle est une pleine et entière célébration de la vie. Quel rapport y a-t-il entre ces deux définitions L'une, celle de Platon, nous demandant d'oublier le monde et ses plaisirs pour vivre dans la méditation. Celle de Nietzsche nous demandant au contraire, mais de célébrer la vie et de la vivre le plus intensément. Parce qu'il dit, c'est adorer, adorer inconditionnellement la vie. Vous voyez vous-même que c'est des définitions totalement contradictoires. Quelle est la bonne, quelle est la mauvaise Quand on nous a dit clairement, champ de bataille, théorie opposée, mais il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Et en fait, ces trois arguments, je les répète pour que nous avions avancions vite. Le premier, l'absence d'objet d'études propre. Le deuxième, la pluralité des systèmes. Le troisième, la non-convergence des points de vue, manifeste en fait, comme dit le même Kant, une dimension essentielle de la philosophie. Cette dimension, mais c'est son aspect de profonde personnalité. Et cette dimension de profonde personnalité, faisant qu'il soit impossible d'assigner à la philosophie, encore une fois, une définition qui aurait une validité unanime et universelle, vous en trouvez une belle illustration chez l'auteur que nous avons évoqué, Nietzsche. À la fin d'une de ses conférences, un garçon est tellement séduit, émerveillé par le discours de Nietzsche qu'il se met à courir derrière lui en lui disant quoi Mais je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple. Et le garçon ajoute Mais je veux surtout que tu me montres le chemin pour bien philosopher. Lorsque le garçon l'interpelle une fois, deux fois, trois fois. Je veux que tu sois mon maître, que moi je sois ton disciple et que surtout tu me montres le chemin pour bien philosopher. Nietzsche s'arrête, le regarde en le disant, mais tu me déçois. Parce que dès le départ, moi je t'ai dit que je suis philosophe. Et en tant que philosophe, dit Nietzsche, j'écris avec mon sang, S-A-N-G. Et il dit, ceux qui écrivent avec leur sang, ils ne peuvent pas et ne doivent même pas être imités. Tu me demandes d'être ton maître, poursuit-il. Tu as oublié également la plus belle leçon de la pédagogie par laquelle j'ai commencé. Quelle est cette belle leçon de la pédagogie il dit celle qui a consisté à te dire dès le départ, mais que ce n'est jamais rendre service à son maître que de continuer à être éternellement son disciple. Jeune homme, le plus grand service que tu peux me rendre, ce n'est pas de répéter après moi ce que j'ai dit et écrit, mais le plus grand service que tu me rendras, c'est de me tuer. Mais quand il dit c'est de me tuer, ça veut dire quoi De me contester. Quand tu m'auras contesté, tu m'auras détruit. Quand tu m'auras détruit, ne dis je vais renaître en toi, mais sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. Et quand il dit, je vais renaître en toi, sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée, il finit par dire, tu me demandes enfin de te montrer le chemin pour bien philosopher. Écoute bien ce que je vais te dire. En philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin, et c'est à toi de l'inventer. Chers et brillants littéraires, tels que je vous imagine, lorsqu'il lui dit, pour finir, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin. Et c'est à toi de l'inventer. C'était une façon de dire quoi Que la philosophie, elle est l'affaire personnelle du philosophe et en tant que telle, elle n'admettra jamais d'accord, faisant qu'il soit rigoureusement impossible de l'enfermer dans les limites d'une seule et unique définition. Et lorsque vous avez franchi cette première étape, la seconde a consisté à suivre le conseil de quelqu'un considéré comme le père de la philosophie que vous le connaissez, de la philosophie occidentale et qui n'est autre que Socrate. C'est Socrate qui dit il semble plus aisé d'emprunter ce qu'elle appelle la ligne oblique, autrement dit, de renoncer à dire ce qu'est la philosophie, mais pour se contenter de dire ce que n'est pas la philosophie. Qu'est-ce que n'est pas la philosophie Vous avez tous répondu à cette question, vous vous en souvenez au début de l'année, pas en octobre, cette année en novembre-décembre. Lorsque, vous vous souvenez, vous avez entrepris de déconstruire euh, étymologiquement le mot philosophie, vous aviez montré, vous vous en souvenez, qu'il y a un préfixe et un suffixe. Le préfixe, c'est quoi C'est philo, et le suffixe, c'est sophie. Philo venant du grec Philo venant du grec Hein Non, non, non, philia. Philia, c'est l'amitié. Philène, philène qui signifie aimer ou bien désirer. Quand j'aime le cinéma, je suis un cinéphile. Quand j'aime Kébémer, je suis un Kébémérophile. Si je n'aime pas Kébémer, le contraire de fil, c'est phobe. Quand j'aime le français, francophile. Quand je n'aime pas le français, francophobe. Donc philo vient du grec philène qui signifie aimer, désirer. Sophie vient du grec Bailen Sophos. Sophos c'est philosophe, c'est l'individu lui-même. Hein? Sophie vient du grec Sophia que l'on traduit pas seulement par sagesse, mais par savoir et sagesse. Parce que chez les anciens grecs, les deux étaient absolument indissociables. Et donc vous avez dit étymologiquement que la philosophie au sens littéral et premier du terme désigne quoi L'amour du savoir et l'amour de la sagesse. Mais en même temps que vous avez dit qu'elle est amour du savoir, amour de la sagesse, mais vous avez dit ce qu'elle n'est pas. On est d'accord Pourquoi lorsque vous avez dit que la philosophie elle est amour Mais parce que vous savez très bien que là où il y a amour, il y a vide. Là où il y a amour, il y a manque. Disons-le, l'amour est toujours symptomatique d'une absence. Pour une raison évidente, en général, on ne peut pas désirer ce que l'on a, mais on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas. Et donc, dire de la philosophie qu'elle est amour du savoir, amour de la sagesse, c'est montrer qu'elle n'est pas possession du savoir et qu'elle n'est pas possession de la sagesse. Rappelez-vous, le philosophe camerounais Marcien Towa, disant, j'ouvre les guillemets, la philosophie est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance. Fin de citation. Et lorsque le penseur camerounais vous disait que la philosophie est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance, c'était une manière de montrer ce que Socrate vous enseigne déjà, à savoir que commencer à philosopher, c'est commencer par reconnaître quoi Qu'est-ce que Socrate vous enseigne Que commencer à philosopher, c'est commencer par reconnaître quoi, mes amis mais commencez par reconnaître sa pauvreté en matière de, de connaissance. Socrate vous a tous appris que le philosophe n'est ni celui qui sait, ni celui qui est sage, mais qui, de manière permanente, tend vers le savoir, tend vers la sagesse, mais attention, sans jamais s'installer de façon définitive, ni dans ce savoir, ni dans cette sagesse. Vous vous rappelez très clairement Platon. Parce que vous savez très bien que même si on vous a présenté euh, Socrate comme le père de la philosophie occidentale, mais vous savez tous que Socrate n'a rien écrit. Hein? Ce que nous savons de Socrate, c'est ce qui nous a été rapporté par ses nombreux disciples. Et parmi ses nombreux disciples, le plus célèbre, c'est bien sûr Platon. Et pour montrer que la philosophie n'est nullement cette possession du savoir ou de la sagesse. Mais rappelez-vous, Platon vous disait, je ne sais pas qui est philosophe, mais au moins je sais qui n'est pas philosophe. Qui n'est pas philosophe, vous vous en souvenez Mes enfants, c'est pas lui, c'est moi. Grial, restez là avec moi. Moi, je veux des 16, des 17 et des 18 jeudi. Donc, c'est là. D'accord Platon disait, je ne sais pas qui est philosophe, mais au moins, euh, je sais qui n'est pas philosophe. Qui n'est pas philosophe, vous vous en souvenez Si la philosophie n'est pas la possession, mais le mouvement par lequel incessamment, permanemment, on tend vers ce savoir et cette sagesse. Qui n'est pas philosophe, disait Platon les dieux ne philosophent pas. Qui n'est pas philosophe Les savants non plus ne philosophent pas. Qui n'est pas philosophe Les ignorants non plus ne philosophent pas. Pourquoi les dieux ne philosophent-ils pas Parce que par définition, Dieu, il est omniscient. Il sait tout. On ne peut pas imaginer un Dieu qui sait tout allant à la quête de ce qu'il possède déjà. Pourquoi les savants non plus ne philosophent pas Parce que par définition, un savant il sait qu'il sait, il est dépositaire d'un ensemble de, connaissances. Pourquoi les ignorants ne philosophent pas Or, Socrate, lui, nous a dit qu'il y a deux conditions pour philosopher. Être ignorant et être conscient de son ignorance. Donc pourquoi ces ignorants dont parle Platon ne philosophent-ils pas Parce que non seulement ils sont ignorants, mais ils sont ignorants de leur propre ignorance. Ou comme vous dites, non seulement ils ne savent pas, Rappelez-vous ce que disait Socrate, non Quand les gens le regardaient, pour parler un français de Paul, avec de gros yeux, hein, une façon de dire, Machallah, c'est le vieillard dont on nous parle, qui a une tête pleine à craquer, il s'arrêtait et Platon dit, il avait ce petit sourire en coin, il s'approchait en vous disant, ne vous trompez pas, hein, vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui a une tête bourrée de connaissances, alors que vous, vos têtes seraient vides. Il leur dit, la différence c'est quoi Vous, non seulement vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Et celui qui croit savoir s'interdit définitivement de savoir. Alors que moi, Socrate, non seulement je ne sais pas, mais au moins, je sais que je ne sais pas. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, il s'est rendu disponible pour aller à la quête du savoir et pour aller à la quête de la sagesse. Et cette idée que la philosophie, dès le départ, n'est pas la possession du savoir, n'est pas la possession de la sagesse, vous en trouvez mille illustrations, mais dans le vaste de la philosophie. Celui qui me vient à l'esprit, c'est des auteurs que vous connaissez, quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Kant, que j'ai cité tout à l'heure. Il vous disait, vous vous en souvenez, il n'existe pas de philosophie que l'on puisse. Il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre. On ne peut apprendre qu'à philosopher et pourquoi il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre, mais parce que justement la philosophie ne se présente pas sous la forme d'un ensemble de connaissances définitivement établies. Non seulement Emmanuel Kant, mais quelqu'un que vous connaissez qui vous est familier, Vladimir, Vladimir Grégoriev. Vous vous en souvenez Que disait Vladimir Grégoriev Hein Que disait Vladimir Grégoriev Oui, mademoiselle, tu peux parler si tu veux. D'accord Mais le morceau que je voulais citer du même texte, c'est quand il dit le philosophe n'enseigne pas, car il ne sait pas. Et après avoir dit le philosophe n'enseigne pas, car il ne sait pas, il ajoute quoi Il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible. Et après, il dit le philosophe, qu'est-ce qu'il fait Il démolit. Qu'est-ce qu'il démolit Les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion. Fin de citation. Quand il dit, je répète, Vladimir Grégoriev, le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ne possède pas la vérité. Mais qu'est-ce qu'il fait Il démolit. Démolit, ça veut dire détruire. Qu'est-ce qu'il démolit Les fausses certitudes de celui qui croit savoir elle le rend ainsi disponible à la réflexion. Fin de citation. Donc il nous a montré que dès le départ, la philosophie devrait renoncer à toute forme de prétention encyclopédique. Ça veut dire quoi Que la philosophie devrait dès le départ renoncer à se présenter comme une somme de connaissances et comme une accumulation de savoir. Et en même temps, il nous a permis de franchir notre troisième étape. Parce que quand il finit par dire, le philosophe démolit les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion, il nous permet de montrer donc que si la philosophie n'est pas un savoir, ou bien comme il dit, si le philosophe n'est pas celui qui sait la philosophie, elle ne pourra alors se présenter que comme une activité de réflexion et comme une activité de remise en question. Troisième étape, mes amis, la philosophie comme réflexion critique, comme remise en question. Je rappelle les deux premières étapes. Qu'est-ce que la philosophie Réponse et conclusion. Elle n'admet pas de définition unanime et universelle. Qu'est-ce que n'est pas la philosophie Conformément à son étymologie, elle n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. Troisième étape, si elle n'est ni savoir ni sagesse, c'est qu'elle est fondamentalement réflexion critique et remise en question. D'abord, chers et littéraires, qu'est-ce que la réflexion vous le savez tous, la réflexion, ainsi que l'indique l'intonation de ma voix et le mouvement de mes bras, de mes mains, la réflexion désigne quoi Réflexion. Un retour de quoi Un retour sur soi, qu'est-ce qui revient sur soi Un retour de l'esprit sur lui-même. Et donc si au sens propre, la réflexion désigne un mouvement de retour de l'esprit sur lui-même, mais ça veut dire quoi En disant de la philosophie quelle est activité de réflexion, cela signifie quoi Que le premier pas que nous esquissons quand nous entrons sur la scène philosophique, pour ainsi dire, ne consistera pas à ajouter des connaissances nouvelles à celles dont nous disposons déjà, non. Mais quand nous commencerons à philosopher, qu'est-ce que nous allons faire Nous allons nous arrêter un peu, intellectuellement parlant. Et quand on s'arrête, c'est pour faire quoi Le bilan. C'est pour faire quoi L'évaluation. C'est pour faire quoi L'examen critique. Bilan, évaluation, examen critique de quoi Mais de l'ensemble des connaissances qui sont déjà installées en moi. Parce que vous êtes d'accord qu'avant que nous commencions à philosopher, notre esprit n'est pas vide, il n'est pas jeune. Il y a déjà en nous quoi Un ensemble d'idées, un ensemble d'opinions, un ensemble de croyances, de convictions. Bref, il y a tout un passé intellectuel qui est déjà là. Donc, qu'est-ce que le philosophe commence par faire de toutes ces idées et opinions qui sont déjà en moi Il commence par simplement les soumettre à l'analyse et à l'évaluation critique, mais de sa propre raison. Vous pourrez être tenté de demander pourquoi le philosophe commence-t-il par convoquer au tribunal de la raison tout ce qui relève de son passé intellectuel Il vous répondra parce que, en général, comme dit quelqu'un qui s'appelle Nietzsche, le malheur de l'homme, c'est d'avoir été enfant. Mais lorsque Nietzsche disait le malheur de l'homme, c'est d'avoir été enfant, ça ne veut guère dire que l'enfant soit forcément malheureux. Vous l'avez compris. Quand il dit le malheur de l'homme, c'est d'avoir été enfant, c'est une manière de montrer pendant cette phase délicate de ma vie intellectuelle qui correspond à celle de l'enfance, alors que mon esprit n'avait pas encore atteint une certaine vigueur et une certaine maturité intellectuelle, qu'est-ce qui s'est passé On m'a enseigné, on m'a transmis, on m'a inculqué et même imposé un ensemble d'idées, alors qu'encore une fois, je n'avais pas la maturité intellectuelle pour me demander est-ce que oui ou non, elles repose sur des fondements solides, est-ce que oui ou non, elles sont vraies ou elles sont fausses. Vous vous rappelez le même philosophe Bertrand Russell. Que dit Bertrand Russell Pourquoi les philosophes commencent par soumettre, j'ai dit, à la réflexion critique toutes les idées et opinions qui étaient en lui, parce qu'il dit, toutes ces idées et opinions, comment elles m'ont été inculquées, j'ouvre les guillemets, sans le consentement ni la coopération de la raison. Et lorsque Bertrand Russell vous dit, toutes les idées et opinions qui sont en moi, elles m'ont été inculquées sans le consentement, l'accord, ni la coopération de la raison. Conséquence, quand nous commençons à philosopher, qu'est-ce que nous faisons Table rase. Table rase, ça veut dire quoi Nous effaçons tout et nous recommençons à zéro. C'est exactement le travail entrepris par Descartes. Le Descartes du discours de la méthode, vous vous en souvenez quand Descartes commence à philosopher, qu'est-ce qu'il dit, mes amis Même s'il parle un français proche du latin du XVIe siècle, qu'est-ce que Descartes dit quand il commence à philosopher Pour illustrer ce double mouvement. Quel est ce double mouvement auquel j'ai fait allusion C'est que le philosophe, il commence par faire quoi Détruire. Et ayant détruit, qu'est-ce qu'il fait Il reconstruit. Pourquoi il commence par détruire Parce que le philosophe, il vous dit, écoutez-moi bien, c'est important. Il commence par se dire, que tout ce qui relève de mon passé intellectuel, on peut le considérer comme un passé d'erreur. Pourquoi tout ce qui relève de mon passé intellectuel serait-il un passé d'erreur Il répond en vous disant, mais parce que c'est un passé d'idées toutes faites. Qu'est-ce que les idées toutes faites C'est des idées à l'élaboration desquelles ma propre raison n'a pas participé. J'ai envie de dire, les idées toutes faites, c'est des sortes de fougues intellectuels. Or, vous êtes d'accord avec moi qu'un feu ben, il est rarement immédiatement proportionnel à mes dimensions. Qu'est-ce que je suis obligé souvent de faire un feu Pour les peuples qui se servent souvent au feu et mes cousins là, on a besoin souvent de le retailler, de le remodeler, mais pour l'adapter à nos propres mensurations. C'est pourquoi le philosophe, il dit, les idées toutes faites, elles sont forcément mal faites. Et comme elles sont mal faites, qu'est-ce qu'il fait Il les détruit. Et je vous ai dit, les ayant détruites, il les reconstruit, mais de façon rationnelle. Et c'est pourquoi donc, je vous ai dit, dans son mouvement, la philosophie reposera sur une double impulsion. Un mouvement de rejet, de destruction, mais ensuite un mouvement d'argumentation et un mouvement de reconstruction. J'ai dit illustration des cas J'ouvre les guillemets quand il commence à philosopher. Je prie un jour l'entière résolution. Ça veut dire quoi La ferme décision de rejeter comme fausse toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance, afin d'en remettre d'autres meilleures ou bien les mêmes, mais lorsque je les aurais ajustées au niveau de ma raison. Fin de citation. Dans ce que Descartes dit, il y a deux mouvements. Le premier, il dit, je prie l'entière résolution de rejeter comme fausse. Mais après, il dit, dans quel but afin d'en remettre d'autres meilleurs ou bien les mêmes, mais lorsque seulement je les aurai ajustés au niveau de ma raison. Ce qui signifie quoi Que parmi ces idées et opinions, il y en a qui sont bonnes, je les garde, comme il dit celles qui sont mauvaises, je les rejette et je les remplace par d'autres meilleures, mais si et seulement si elles ont été soumises à l'évaluation critique de ma propre raison. Vous en retenez non seulement ce double mouvement de destruction, de reconstruction, mais la dimension profondément rationnelle de la philosophie. Parce que Descartes dit, lorsque je les aurai ajustés au niveau de ma raison. Une manière de montrer qu'en philosophie, la raison, elle est le seul critère de validité. Que la raison est la seule instance de légitimation. Ou pour le dire en langage plus simple, seule la raison décide du vrai du faux, du bien, du mal, du juste, de l'injuste, du permis, de l'interdit. Bref, c'est la raison qui décide de tout. Et rappelez-vous, le même philosophe auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, Marcien Towa, il dit, j'ouvre les guillemets, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Fin de citation. Et lorsque Marcien Towa dit, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée, ce qui revient à dire, comme j'ai montré tout à l'heure, mais que la philosophie, elle se veut profondément rationnelle, et c'est la raison, encore une fois, mais qui est au cœur de ses préoccupations. Et cela permet de montrer que lorsque nous avons dit de la philosophie qu'elle est réflexion critique, ce qui signifie qu'elle va reposer sur les trois piliers que vous connaissez, quels sont les trois, euh, euh, les trois piliers et les trois moteurs de l'activité philosophique C'est le doute, vous le savez très bien, c'est l'étonnement et le questionnement. Mais quand nous disons que la philosophie, elle est fille du doute, elle est fille de l'étonnement, elle est fille du questionnement, mais vous savez très bien, je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail, qu'il ne suffira pas de douter pour philosopher, qu'il ne suffira pas de s'étonner pour philosopher, qu'il ne suffira pas de questionner pour philosopher. Ça, vous le savez très bien. On est d'accord on n'a pas besoin d'entrer dans le détail. Ce qui signifie quoi Qu'on peut douter sans philosopher, on peut s'étonner sans philosopher, on peut questionner sans philosopher. Mais dans tous les cas, dans le doute, l'étonnement, le questionnement, c'est la même idée qui s'exprime. Parce que vous êtes d'accord que celui qui doute, s'étonne, questionne, c'est celui qui ne sait pas et qui cherche à savoir. Et cela permet de montrer quelle est l'attitude la posture dans laquelle s'installe le philosophe à l'égard de toute chose. C'est une posture gouvernée par quoi Par le soupçon, par la méfiance, par la vigilance et surtout par la euh, réflexion critique et par la remise en question. Et ça permet de faire la différence entre le philosophe et celui-là qui ne philosophe pas, que vous appelez comment souvent l'homme du, l'homme du sens commun. Quelle différence y a-t-il entre eux Vous l'avez compris. C'est qu'un tel homme quand bien même est-il doué de raison, il ne s'élève presque jamais à un usage critique de sa propre raison. Et en disant que l'homme du sens commun ne s'élève presque jamais à un usage critique de sa propre raison, c'est une manière de montrer que là où le philosophe, en face du monde, entre guillemets, il met un gros point d'interrogation pour dire quoi Que le monde n'est ni connu ni compris. Je pourrais même dire que pour le philosophe, le monde est rigoureusement inconnaissable. L'homme du sens commun, lui, il n'est pas dans cette attitude dubitative, de doute. Il n'est pas dans cette attitude d'interrogation. Parce que pour lui, le monde, j'ai envie de dire, il est transparent, mais comme derrière un verre d'eau ou derrière cette bouteille. Ça veut dire quoi Qu'il y a des questions que se pose le philosophe et que ne se pose pas l'homme du sens commun. Pourquoi Parce que je vous ai dit, l'homme du sens commun est tellement familier au monde qu'il croit le connaître et en tant que tel, il ne doute presque jamais, presque ne s'étonne jamais et presque ne se pose pas de questions. Il y a un ouvrage, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on a dû sans doute vous le, euh, vous le présenter, qui est un ouvrage de vulgarisation et qui s'appelle Le monde de Sophie. Certains d'entre vous en ont entendu parler. L'auteur de l'ouvrage Le monde de Sophie, c'est quelqu'un qui s'appelle Justin Garde, J-O-S-T-I-N. Sophie, c'est sa propre fille. Et dans cet ouvrage, Le Monde de Sophie, il essaie de manière très terre à terre et imagée, mais d'initier sa fille à la philosophie. Et il y a un passage dans lequel la fille Sophie lui pose la question, mais qu'est-ce qu'un philosophe Et quand il lui pose la question, qu'est-ce qu'un philosophe La réponse consiste à dire, j'ouvre les guillemets, un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Fin de citation. Et lorsqu'il répond en disant un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde, cher littéraire encore une fois, l'expression quelqu'un qui n'a jamais pu s'habituer au monde signifie quoi Quelqu'un qui n'a jamais pu s'habituer au monde, donc c'est quelqu'un qui est éternellement quelqu'un qui est éternellement étrange étranger. Pourquoi le philosophe est comme éternellement étranger Mais je vous ai dit, parce que pour lui, le monde est rigoureusement inconnaissable. C'est pourquoi, de manière permanente, il vit dans l'émerveillement. Parce que le philosophe, chaque matin qu'il se réveille, mais considère qu'il pourra découvrir une vérité qu'il ne possédait guère la veille. Parce qu'encore une fois, pour lui, le monde, il ne peut jamais être compris, jamais être connu de façon définitive. Et là même Sophie, deuxième question. Après les avoir dit qu'est-ce qu'un philosophe et que son père répondent, quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde, il dit, mais comment le monde se présente-t-il alors pour un philosophe Et quelle est la réponse Il dit pour un philosophe, j'ouvre les guillemets, le monde est mystérieux, le monde est énigmatique et le monde est étrange. Fin de citation. Quand il dit à sa fille Sophie, qui lui pose la question, comment le monde se présente-t-il pour un philosophe et qu'ils répondent, le monde, il est mystérieux, le monde est énigmatique, le monde est étrange, mais ça veut dire encore une fois que par les lumières de la raison, que va faire le philosophe Tenter de percer les mystères du monde, de résoudre ses énigmes et de lever son étrangeté. Comment le monde se présente-t-il pour l'homme du sens commun La réponse, on peut aller la chercher chez Bertrand Russell toujours. Il répond en disant, j'ouvre les guillemets, pour un tel homme, l'homme du sens commun, le monde tend à devenir fini, défini, évident. Et lorsque Bertrand Russell vous dit, pour un tel homme, l'homme du sens commun, j'ouvre les guillemets, le monde tend à devenir fini, défini, évident, vous voyez la différence vous-même avec le philosophe. Le philosophe, le monde mystérieux, énigmatique, étrange, l'homme du sens commun, le monde fini, défini, évident. Et c'est pourquoi donc, on pourra montrer qu'en tant que la philosophie, elle est réflexion critique, elle permet d'aller au-delà. Au-delà de quoi Des préjugés, des idées reçues, des croyances naïves et spontanées pour permettre de découvrir le sens profond et ultime de la réalité. Et c'est donc une manière de montrer que l'homme du sens comme lui, il est prisonnier. Prisonnier de quoi Mais de ce qu'on appelle le cercle des évidences établies. Et en tant que tel, l'homme du sens commun, on dira, c'est un conformiste. Pourquoi conformiste Parce qu'il adhère, il accepte et se soumet de façon aveugle, naïve, j'ai dit, à toutes les idées, toutes les vérités, mais qui lui viennent de la société. Donc, quelle différence fondamentale il y a entre lui et le philosophe Mais c'est qu'un tel homme, il lui manque l'indépendance intellectuelle. Et là où il lui manque l'indépendance intellectuelle, ça veut dire quoi L'homme du sens commun, il vit avec les idées des autres, là où le philosophe, lui, il vit avec les siennes propres. Vous vous rappelez la philosophe française Jacqueline Russe Qu'est-ce que disait Jacqueline Russe Recevoir le baptême philosophique. Elle dit c'est renaître une seconde fois et elle ajoute c'est repartir de zéro. Et quand elle dit Jacqueline Russe, RU2S seulement, sans E, recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois. Il s'agit de quelle renaissance Sans doute qu'il ne s'agit pas d'une renaissance biologique, mais il s'agit d'une renaissance intellectuelle. Une première fois, j'étais né. Je considérais que le monde est marqué du saut de l'évidence. Mais quand elle dit c'est renaître une seconde fois, mais ça veut dire quoi Je décide de poser un regard neuf sur la réalité un regard neuf gouverné, comme on l'a dit, par le doute, par l'étonnement, par le questionnement, bref, qui s'impose du fait qu'on part du principe, encore une fois, qu'on ne pourra jamais avoir une connaissance rigoureuse et définitive du monde. Et donc, dans cette perspective-là, on conviendra que cette réflexion critique, développée systématiquement par le philosophe, l'installe dans quel type de rapport avec les institutions établies, l'installe forcément, mais dans des rapports de conflit. Et donc la philosophie, elle est en conflit avec toutes les institutions, avec l'État, avec la société, avec la religion, parce que gouvernée par quoi Par la critique, par la contestation et par la subversion fondamentale, mais de toutes les vérités établies. Et vous le savez très bien, la conséquence c'est que dans la société, le philosophe, quelle est la place il occupe Mais il occupe une place marginale. Pourquoi une place marginale J'ai même envie de dire qu'il est une sorte d'ennemi public numéro un. Pourquoi Parce qu'ayant chaque fois le courage intellectuel de dire non là où tout le monde dit oui et d'avoir le courage intellectuel mais de penser à contresens de la foule. Vous le savez très bien, la conséquence souvent, il est marginalisé, euh, il est exilé et même dans le cas de Socrate et de Galilée, ben, son destin est d'être condamné à mort. Une manière donc de montrer très clairement que cette subversion et cette critique radicale et systématique fait que, encore une fois, le philosophe, il ne peut qu'être en conflit avec toutes les vérités et avec l'ensemble des... Euh, avec toutes les vérités et avec l'ensemble des conventions établies déjà dans la société. Et cela donc nous permet, pour vraiment avancer vite, de vous montrer très clairement que cette critique fondamentale est ce qui gouverne l'activité philosophique, qui est donc non pas une pensée du oui, de soumission et d'acceptation, mais une pensée du non, de la critique, de la contestation et de la remise en question. Vous vous rappelez la belle image qui est employée par Alain, qui nous montre d'une certaine manière que le oui est le signe, de quelqu'un, que le oui est le signe de quelqu'un qui dort. Hein, si on théâtralisait, on dirait que Alain nous dit clairement deux individus, l'un disant oui et l'autre disant non. Il montre clairement que l'activité intellectuelle n'est pas dans le fait de dire oui, mais elle est souvent dans le fait de dire non. Il dit, quand deux individus sont là, celui qui dit oui, vous le regardez, mais vous avez quel sentiment Vous avez le sentiment qu'il fait un mouvement d'arrière en avant pour dire oui. Ça veut dire quoi On a le sentiment qu'il dort. Mais il dit au contraire, regardez celui qui dit non. Il ne donne pas l'impression de dormir, mais au contraire, il secoue énergiquement la tête. Et Alain finit par dire quoi Une très belle chose. Si vraiment vous êtes encore de bons littéraires, il finit par dire, j'ouvre les guillemets, lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. Fin de citation. Et lorsque Alain dit, vous l'avez bien compris, lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent, l'expression les rois reviennent signifie que le oui est synonyme de quoi Hein De quoi De soumission Oui, plus, plus fort que soumission même. Hein, quand il dit les rois reviennent, oui, j'ai entendu le mot, il est même synonyme d'esclavage. Alors que non, il est synonyme quoi De liberté mentale et intellectuelle. Maintenant, pour franchir notre quatrième étape, nous allons nous dire qu'à partir du moment où la philosophie n'est pas un savoir, que philosophie ne se réduira jamais à l'assimilation d'un contenu doctrinal, cela va donner à la philosophie un privilège qu'aucune des autres disciplines ne pourra revendiquer. Lequel C'est que lorsque la philosophie, elle n'est que réflexion, cela lui permet non seulement de se penser et de s'interroger elle-même, mais de réfléchir sur tout ce que nous savons, sur tout ce que nous croyons savoir. C'est ainsi qu'elle pourra réfléchir pour être fidèle à un programme sur le mythe, sur euh, la science, sur la religion et même sur la magie. Donc, quatrième étape, rapport entre la philosophie et les autres formes de savoir. Première étape, je rafraîchis toujours la mémoire pour que vous teniez le fil conducteur jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la philosophie Conclusion à laquelle nous sommes parvenus. Elle n'admet pas de définition unanime et universelles. Qu'est-ce que n'est pas la philosophie du point de vue de son étymologie Elle n'est pas la possession du savoir, encore moins de la sagesse. Troisième étape, si elle n'est pas savoir, si elle n'est pas sagesse, c'est qu'elle est réflexion critique. Quatrième étape, si elle n'est que réflexion, elle peut penser l'ensemble des savoirs humains disponibles. Quel rapport la philosophie entretient-elle avec le mythe Vous savez tous que le mythe est le premier système d'intelligibilité, mode de connaissance, élaboré par les hommes. En tant que discours ou récit, il est pré-philosophique et même il est pré-scientifique parce qu'il a été le premier moyen par lequel l'homme a pu répondre aux questions qu'il se posait relativement à lui-même, au monde et aux composantes de ce monde-là. On retiendra quatre aspects essentiels permettant de faire la différence entre la philosophie et le mythe. Premier aspect, c'est qu'en tant que discours et récit, le mythe, il est fabuleux, il est imaginaire. Deuxième aspect du mythe, en plus d'être fabuleux, imaginaire, le mythe, il est populaire. Troisième aspect du mythe, en plus d'être fabuleux, imaginaire, populaire, il est dogmatique. Et enfin, par la nature de l'explication qu'il donne, le mythe constitue quelque part un saut dans l'irrationnel. Pourquoi le mythe est fabuleux imaginaire C'est la parenté avec le conte. Mais parce que le mythe, il s'inscrit pour ainsi dire en dehors de l'histoire. Le mythe, vous le savez très bien, ne rapporte pas des faits et des événements réels. Le mythe est une construction de l'imagination par laquelle l'homme cherche à dire l'origine de telle chose ou l'origine et le pourquoi de telle autre chose. Le mythe, il est populaire, nous avons dit deuxième aspect, au sens où le mythe est toujours produit par une communauté humaine dont il exprime la culture et je pourrais même dire dont il manifeste la vision du monde. Troisième aspect du mythe, qu'est-ce que j'ai dit Il est dogmatique. C'est sa parenté avec la religion. Pourquoi dogmatique Parce qu'une fois que le mythe a été dit, sa vérité est en quelque sorte soustraite à l'examen critique de la raison. Donc sa vérité devient intemporelle, définitive et acquiert même une valeur sacrée. Enfin, même si le mythe, en tant que discours ou récit, il est cohérent, d'où vient l'irrationalité de sa démarche, c'est que vous le savez très bien. Le mythe n'explique pas de façon mathématique à la façon de la science, mais le mythe, il explique l'origine de toute chose par l'action de quoi Des dieux, par l'action euh, des esprits, par l'action des forces occultes et des êtres surnaturels. Et ces quatre aspects, sans que j'ai besoin d'entrer dans les détails, vous permettent vous-même de faire la différence entre la philosophie et le mythe. Si la philosophie n'est pas le mythe, est-elle la religion Non. C'est Arthur Schopenhauer qui me semble tracer une ligne de démarcation nette en disant, je vous le guillemets, la philosophie n'a pas affaire au Dieu, AUX, et en retour, elle demande au Dieu qu'il la laisse tranquille. J'ai envie de le demander, est-ce que c'est n'est pas toi qui vas laisser les dieux tranquilles Et lorsque avoir dit, la philosophie n'a pas affaire aux dieux, mais en retour, et en retour, elle demande aux dieux de la laisser tranquille, ça veut dire qu'il est en train de tracer une ligne de position radicale entre la philosophie et la religion. Mais le conflit ou l'opposition présumée, présupposée entre philosophie et religion, nous savons ou nous comprenons d'où est-ce qu'il vient. Cela résulte du fait que philosophie et religion ont des socles différents, des principes directeurs différents. Quel est le principe de la religion, mes amis Quel est le principe directeur de la religion C'est la foi. Quel est le principe directeur de la philosophie La raison. Et on a l'habitude de montrer que foi et raison commandent chez l'homme des attitudes différentes. On est d'accord Quelle attitude est-elle commandée par la foi La foi commande chez l'homme quelle attitude oui, l'adoration. Oui, la soumission, la vénération. En tout cas, l'adhésion. Adhésion, mais une adhésion qui n'est pas rationnelle. Une adhésion qui est émotionnelle et sentimentale. On est d'accord Une adhésion émotionnelle et sentimentale à quoi à des vérités absolues. Pourquoi absolues Parce que vous le savez très bien, les vérités religieuses, elles n'ont pas une origine humaine, mais elles ont une origine divine. Et là où la foi, comme vous avez dit, commande chez l'homme, exige une attitude gouvernée par l'adhésion émotionnelle, sentimentale, la vénération, la soumission. La raison, elle est souvent synonyme de quoi La raison, elle est souvent synonyme de quoi, mes amis Elle est souvent synonyme de réflexion, oui, de doute, de critique et de conteste, de contestation et de remise en question. Et c'est pourquoi le conflit supposé entre philosophie et religion, il prend souvent vite les allures d'une opposition entre ce qui relève de l'ordre de la foi et ce qui relève de l'ordre de la, de la raison. Rappelez-vous le même Martien Toa auquel on a fait allusion. Vous vous en souvenez Pourquoi la philosophie entre-t-elle en conflit avec la religion Il répond en disant, du fait que celle-ci, c'est la religion. Pourquoi la philosophie entre-t-elle en conflit avec la religion Il dit du fait que celle-ci se veut l'autorité absolue. Dans quel domaine Dans le domaine de la pratique comme dans le domaine de la, vérité, de la vérité. Donc ça veut dire clairement quoi Que très souvent on considère, mais que foi et raison sont rigoureusement incompatibles. Parce qu'il dit, Martien dans ce texte que vous connaissez très bien, que la vérité religieuse, elle est de l'ordre de la révélation, alors que la vérité philosophique, elle n'est pas de l'ordre de la révélation, mais elle est de l'ordre de la conquête rationnelle. Pourquoi Mais parce que vous le savez très bien, dans la religion, on pense que l'esprit humain est frappé d'infirmité autrement dit, mais qu'il y a des vérités qui seraient hors de portée de cette raison. Et ces vérités qui sont hors de portée de notre raison, religieusement, on nous demande d'accepter qu'elles nous soient transmises et révélées, mais par les envoyés de Dieu. Et c'est pourquoi donc, on a l'habitude de montrer dès le départ, mais que philosophie et religion ne peuvent être que marquées par l'hétérogénéité de leur démarche. Cette opposition radicale entre l'ordre de la foi et l'ordre de la raison, vous en trouvez des usations chez quels auteurs par exemple Quel auteur connaissez-vous et qui montre, oui, que foi et raison sont incompatibles, antinomiques et contradictoires Quel auteur par exemple Blaise Oui, d'accord, Blaise Pascal, je suis d'accord, c'est un bel exemple. Qui d'autre Hein Je n'entends rien. D'accord, arrêtons-nous à Pascal, c'est déjà bon. Pascal il montre, oui, clairement, que les raisons du cœur, pour ainsi dire, sont étrangères à la raison elle-même. Une manière de montrer que ce que le cœur sent, mais la raison est incapable de le, de le prouver. Vous vous rappelez, il répond à Descartes. Parce que c'est Descartes qui, dans le discours de la méthode, et même plus tard dans les méditations métaphysiques surtout, qui essaie de faire quoi D'apporter des preuves, mais des preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Et vous vous rappelez que Pascal dit à Descartes, ce Dieu dont tu parles, ce Dieu que tu prétends prouver par ta raison, c'est ton Dieu à toi. Pascal dit, mon Dieu à moi, j'ouvre les guillemets, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Ismaël, et non pas ce Dieu que tu prétends découvrir, mais par ta pauvre raison. Pourquoi il dit, mon Dieu à moi, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Ismaël, et non pas ce Dieu que tu prétends découvrir par ta pauvre raison. L'expression pauvre raison signifie que pour Pascal, la raison est incapable de prouver Dieu. Pourquoi Parce que, dit-il, la raison, c'est l'infiniment petit. Et là où la raison humaine, c'est l'infiniment petit, Dieu, c'est l'infiniment grand. Et Pascal demande, comment pouvons-nous, par l'infiniment petit, percer et découvrir le mystère de l'infiniment grand qu'est Dieu Avant de dire ce que vous chantez par cœur, Dieu, il est sensible au cœur et non pas à la raison, qu'il s'éprouve mais ne se prouve pas. Une manière de montrer dans tous les cas que ce que, ce que le cœur sent, la raison est incapable de l'exprimer. Mais autant dans cette première approche, on montre que foi et raison s'excluent, incompatibles, autant ben, certains ont tenté de les concilier de montrer qu'en réalité, toute séparation entre foi et raison ne peut être que préjudiciable à l'homme. Parce que foi et raison, d'après cette perspective, constituent, comme j'ai envie de dire, deux foyers lumineux qui permettent à l'homme d'éclairer les chemins de son existence. Une manière de montrer que la raison ne saurait aller seule, de la même manière que la foi ne saurait aller seule. C'est la perspective, vous le savez, de tous les théologiens chrétiens du Moyen Âge, euh, tels que Saint Thomas, Saint Augustin. D'abord, rappelez-vous Saint Thomas, j'ouvre les guillemets, la foi ne doit pas éviter la raison, elle doit la rechercher pour s'allier avec elle. Fin de citation. Et lorsque saint Thomas dit, la foi ne doit pas éviter la raison, elle doit la rechercher pour s'allier elle, c'est une manière de montrer que c'est la jonction ou la conjonction des deux qui permet à l'homme, comme j'ai dit, mais de bien mener sa vie. Vous la trouvez cette même idée chez, j'ai dit, Saint Augustin, oui, dans son ouvrage Les Confessions un garçon, Saint Augustin est un père de l'Église catholique du Moyen Âge. Dans cet ouvrage-là, Les Confessions, un garçon qui vient de se convertir euh, à la religion chrétienne lui dit, maintenant Saint-Père que je suis devenu chrétien, est-ce que euh, je devrais définitivement enterrer ma raison pour me contenter de ce que disent les saintes écritures de la Bible Vous vous rappelez tous de la réponse qui est donnée par Saint Augustin, consistant à dire, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. Fin de citation. Vous l'avez compris lorsqu'il dit, je répète, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. C'était une manière de dire que lorsque la raison, elle va seule, elle peut être préjudiciable à l'homme. Parce que la raison à elle seule, elle peut conduire à l'égarement et à la perdition. Vous êtes d'accord avec moi que Donc la raison pour qu'elle ne nous conduise pas à la perdition et à l'égarement, elle doit être encadrée, bornée et éclairée par la foi. Mais il dit, à l'inverse, la foi ne saurait aller seule. Parce que quand la foi va seule, elle devient ignorante et inconsciente de ses propres motivations. Elle devient une foi aveugle et forcément dangereuse qui engendra dogmatisme. L'enfant aîné du dogmatisme, c'est le fanatisme. Et le fils premier du fanatisme, c'est le terrorisme. Et l'enfant gâté du terrorisme, c'est le crime gratuit. Mais si la philosophie n'est pas la religion, même si, même si, elles ont en commun le fait de répondre au même type de questions, la question du pourquoi, les questions d'ordre métaphysique, et permettent à l'homme de satisfaire son aspiration à la spiritualité. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, je répète Toutes les deux répondent au même type de questions, la question du pourquoi. Les questions d'ordre métaphysique que vous connaissez du genre, moi homme qui suis-je, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, pourquoi je suis là, y a-t-il une vie après la mort, la vie elle-même a-t-elle un sens, ou comme dit Albert Camus, vaut-elle la peine d'être vécue Ces questions sont posées et répondues aussi bien par la philosophie que par la religion. Maintenant, si la philosophie n'est ni le mythe, ni la religion, est-elle la science Il est clair que non. Parce que vous le savez très bien, philosophie et science appartiennent à deux domaines distincts, on va dire, mais de l'activité intellectuelle des hommes. Historiquement, mes collègues vous l'ont déjà dit de brillante manière, trois types de relations entre la philosophie et la science. L'Antiquité grecque d'abord, qui consacre, j'ai envie de dire, une période de confusion, ou en tout cas d'indistinction entre la philosophie et la science. Vous vous rappelez de l'expression qui était employée pour l'Antiquité grecque, philosophie égale mère des sciences, mais au sens où le mot philosophe permet de désigner et de couvrir tous les domaines de l'activité intellectuelle. Que vous fussiez mathématicien, botaniste, géomètre, on vous appelait philosophe. Remarquez que ceux que vous appelez mathématiciens, euh, Thalès, euh, Euclide, oui, Pythagore, dans l'Antiquité, n'étaient pas appelés mathématiciens, ils étaient appelés philosophes parce qu'on considérait alors les mathématiques comme une partie de la philosophie elle-même. Deuxième étape, c'est le 16e siècle. Le 16e siècle inaugure une période de rupture, d'émancipation des différentes sciences qui vont prendre leur indépendance progressive pour chacune revendiquer un objet d'étude spécifique et une démarche propre. Et enfin, 19e siècle qui inaugure une nouvelle relation marquée par des rapports d'interdépendance, par des rapports de complémentarité. Maintenant, trois niveaux de séparation entre la philosophie et la science pour aller vite. Elles se distinguent de par leurs objets d'étude, elles se distinguent de par leurs méthodes ou démarches, et enfin, elles se distinguent de par leur finalité. Objet d'étude, démarche ou méthode, finalité, voilà les trois lignes de rupture entre la philosophie et la science. Et on peut en inférer tout de suite que la finalité de la technoscience, pourquoi technoscience, vous le savez très bien, parce qu'aujourd'hui, il est devenu impossible de tracer une frontière entre ce qui relèverait du domaine de la recherche scientifique et ce qui relèverait du domaine de l'activité technique. Parce que même si historiquement, la technique a précédé la science, la technique pour se perfectionner devra attendre la science. Mais la science, en ce tour, pour avancer, elle est obligée de mobiliser d'énormes moyens techniques. Ce qui fait qu'il euh, n'y a plus de rapport de rupture, mais interdépendance. Et j'ai dit impossibilité de tracer la frontière entre recherche scientifique et activité technique. Pourquoi donc on dit on est dans l'ère, mais de la technoscience Et vous le savez très bien, c'est parce que la science fonctionne selon deux aspects. Un aspect de théorie qu'on appelle la science pure ou désintéressée. Et l'autre aspect du point de vue de ces pratiques, mais qui donne naissance à la technique. Je vous ai dit aujourd'hui, au moment où nous parlons, la technique est une application de la science. Mais attention, qu'est-ce que je vous ai dit Deux point de vue historique, l'homme a d'abord été homo faber, fabricateur d'outils, avant d'être sapiens, sapiens. Pour une raison évidente, l'homme est un être de besoin. Et comme Gisant Paul Sartre, le besoin est une faille dans l'organisme. Et donc, l'homme ne pouvait attendre la science pour véritablement élaborer des moyens techniques. Je me rappelle que M. de l'école primaire nous disait des techniques archaïques, rudimentaire, rudimentaires, mais retenons que l'essentiel, c'est qu'elles étaient aptes à permettre à l'homme de satisfaire ses besoins. Maintenant, la question de l'utilité. Je passe très vite parce que nous avons montré implicitement qu'il ne sert à rien et même qu'il est impossible de comparer ou d'opposer philosophie et science parce que véritablement, elles ne s'appliquent pas aux mêmes objets d'études, donc ne répondent pas aux mêmes questions et ne permettent pas à l'homme mais de satisfaire les mêmes besoins. Quelle est la finalité de la science et de ses applications techniques Nous voulons dire c'est une finalité d'ordre matériel. Parce que dans l'aventure de la science, ça vous le savez mes amis, L'homme n'a visé que l'amélioration, mais de ses conditions matérielles d'existence. Quelle serait la finalité de la philosophie Elle ne peut nullement être, mais d'ordre matériel. Vous vous rappelez, entre guillemets, docteur Socrate se proclamant, non pas comme sa mère Fénarette, sage-femme, médecin des corps, mais comme médecin des âmes et comme médecin des esprits. Donc si la philosophie a une finalité, elle ne peut pas être matérielle. Quelle peut être la finalité de la philosophie Je ne sais pas trop, mais peut-être d'ordre moral, d'ordre intellectuel et d'ordre spirituelle. Socrate, il nous montre très clairement que lorsque l'homme est en proie à certaines situations limites, pour employer l'expression de Kaldiaspeuse, Manam Boubak Hein? Comme c'est le cas. et que je sois là à dire Max sama yaay maag sama ndey est-ce que ça me bi est-ce que ça me ma mais Socrate vous a enseigné tout à l'heure quoi que si vous vous rendez aux côtés euh, du médecin euh, d'un côté il va vous rendre plus malade on est d'accord il va vous donner Khaouma et ou des Parasamol et des piqûres alors que vous n'êtes pas malade de votre corps. Votre médecin, c'est qui C'est bien sûr Socrate, comme je l'ai dit, se proclamant non, pas médecin des corps comme sa mère Fenaret, mais médecin des âmes et médecin des esprits. Une manière de dire qu'il y a des questions auxquelles aucune science ne permet de répondre. Et il y a des types de besoins, mais face auxquels la technoscience est impuissante à apporter des réponses. Vous vous rappelez de quelqu'un qui s'appelle Edmund Husserl Que disait Edmund Husserl pour montrer les limites de la science Il disait, j'ouvre les guillemets, face à la détresse de notre vie, la science n'a rien à nous dire. Et lorsque Edmund Husserl disait, face à la détresse de notre vie, la science n'a rien à nous dire. Qu'est-ce que la détresse de notre vie C'est les situations que j'ai évoquées. Quand je suis dans le désespoir, dans l'angoisse, dans la maladie, dans la misère. Donc dans ces situations, il dit la science n'a absolument rien à nous dire. Qui a quelque chose à nous dire Ou la philosophie, ou la religion, mais dans tous les cas, pas la science. Je me rappelle de quelqu'un qui s'appelle Gilles Deleuze dans un article consacré au journal français, L'été de Marianne. Il disait, heureusement même, mais que la philosophie soit inutile. C'est paradoxal. Pourquoi il dit heureusement que la philosophie soit inutile Il dit, mais parce que nous sommes dans un monde où tout sert à quelque chose. Nous sommes dans un monde où nous écrasons, où nous sommes étouffés, mais sous le poids de l'utilité. Et il dit, dans un monde où tout sert à quelque chose, le mérite de la philosophie est de ne servir à rien. Et il dit, parce qu'elle ne sert à rien, qu'elle est belle. Vous êtes de bons littéraires. Quand il dit c'est parce que la philosophie ne sert à rien qu'elle est belle, vous savez qu'il tronque le mot célèbre de qui Implicitement, il reprend le mot célèbre de qui En disant c'est parce que la philosophie ne sert à rien qu'elle est belle. Il reprend le mot de qui C'est parce que la philosophie ne sert à rien qu'elle est belle. Je dis implicitement, il reprend qui Mais Théophile Gauthier, il n'y a de vraiment beau et que tout ce qui est utile, comme la philosophie, elle, elle n'est pas utile, elle n'est pas lade, mais elle est, elle est belle, elle est même infiniment belle. Gilles Deleuze, il dit même quelque chose qui va vous faire rigoler. Il dit dans un monde où même les baisers que vous déposez sur les joues du copain, de la copine de madame, il dit, c'est calculé en fonction, mais du poids de la poche et du compte bancaire. Les femmes m'excuseront et madame lui m'excusera. Il dit plus vous avez votre compte bancaire rempli, elle vous embrasse à vouloir vous étouffer. Mais plus la poche est vide, c'est à peine si au sommet du crâne, elle vous dépose un petit baiser. Et donc il dit dans un monde où tout sert à quelque chose, le mur de la philosophie est de ne servir à rien. Bref, mes amis, dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, vous avez fermé les pages de la question qu'est-ce que la philosophie Et vous avez vu que dans toute la deuxième partie, vous avez répondu à une question. Quelle est la question à laquelle répondent les leçons du domaine numéro 2, la vie sociale C'est la question anthropologique, bien sûr. C'est la question, je n'entends rien. C'est la question, qu'est-ce que l'homme Avant d'entrer dans les détails de la question, qu'est-ce que l'homme Vous me demanderez, vous me permettrez de de saluer ma, collègue Madame Lee qui nous a fait l'honneur euh, de nous retrouver ici. de me demander depuis quand les lits et les dialogues se mêlent de philosophie, parce que la philosophie entre les mains des policiers c'est une autre affaire. Mais bon, on lui dit merci d'avoir été là. Vous l'applaudissez pour l'accueillir en grande dame. Et donc, elle nous permettra d'aller au bout et ensuite, si elle en éprouve le besoin, ben, de revenir et d'y ajouter du sien. Parce que la philosophie, elle n'est belle que lorsque vraiment elle est féminine et lorsqu'elle est prise en charge par une voix féminine. Et donc, ensemble, on va souffrir, vous et moi, et après, elle va nous bercer au son de sa douce et gentille voix pour nous permettre de revenir un peu sur certains aspects. Donc, dans le domaine numéro 2, la première leçon, c'est laquelle qui ouvre le domaine numéro 2 La leçon inaugurale du domaine numéro 2, c'est la leçon qui s'appelle On va réviser ensemble, lentement et sûrement. La première leçon du domaine numéro 2, la vie sociale. Nature et culture. Mais bon Dieu, la première leçon du domaine numéro 2 À trois jours de l'examen, Madame Lee va se pencher si ses élèves sont là. Donc, dans cette leçon, à la fin, à la question qu'est-ce que l'homme, quelle est la réponse que vous avez apportée Je hmm? J'entends rien. Vous avez montré que l'homme ne se définit ni par la seule nature, ni par la seule mais qu'il est, pour employer le terme célèbre de Edgar Morin, qu'il est un être bio-culturel, Pour dire quoi Qu'il est, il est à la fois naturel et culturel. Ça, même les peuples l'ont compris, d'accord Une manière de montrer encore une fois ben, que l'homme, il est à la croisée des chemins, au point de rencontre. Entre quoi Entre l'inné et entre l'hérédité et Hérédité et vous n'êtes pas des littéraires. Je vais vous appeler comme mes, les élèves là-bas. Je dis, vous êtes des littérailleurs. Comme vos grands-parents étaient des tirailleurs, vous, vous êtes des littérailleurs du français. Parce que des littéraires se nourrissent d'abord de littérature. Or, vous faites maternelle terminale sans avoir lu aucun livre sérieux du début à la fin. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont dans ce cas. Qui n'ont jamais lu un seul livre sérieux de la maternelle à la terminale. Et eh, vous dites, nous sommes des littéraires. Vous êtes des littéraires, vous n'êtes pas des littéraires. Vous n'avez jamais rien lui c'est terrible. Hein? D'accord, donc entre l'hérédité et l'héritage, entre le biologique et le social, oui, bref, entre le naturel et le culturel. Mais vous avez montré que l'homme se définit plus par le culturel que par le, nature, que par le naturel. Une manière de montrer que ce n'est pas l'aspect bios qui définit l'homme, mais qu'est-ce qui définit l'homme La dimension culturelle. La culture, on va dire, elle est l'essence de l'homme. L'essence d'une chose, donc l'essence d'une chose, c'est ce que cette chose a en propre et qui la distingue des autres. Donc quand nous disons de la culture qu'elle est l'essence de l'homme, ça veut dire qu'elle est ce qui caractérise l'homme, le distingue des autres animaux, elle l'élève d'une certaine manière au-dessus de la nature. Une manière de montrer donc que pour l'essentiel, l'animal est seulement ce que la nature a fait de lui. Et là où l'animal est seulement et entièrement ce que la nature a fait de lui, l'homme, qu'est-ce qu'il est, mes amis Est-il ce que la nature a fait de lui Il est quoi alors hein? L'animal est seulement ce que la nature a fait de lui. On va dire l'homme, il est ce qu'il fait de ce que la nature a fait, a fait de lui. Autrement dit, l'homme, il est ce qu'il se fait lui-même. Une manière donc de montrer que le rapport de l'animal à la nature, c'est quel type de rapport L'animal est un être entièrement soumis et déterminé par la nature. Vous vous rappelez Jean-Jacques Rousseau Si un animal vivait pendant mille ans, au bout de la millième année, dit Rousseau, il, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Vous avez compris ce qu'il veut dire en disant si un animal vivait pendant mille ans, au bout de la millième année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Donc quelle est la qualité distinctive de l'homme et de l'animal C'est la perfectibilité qui habite l'homme et qui serait absente de la stricte condition animale. Une manière donc de montrer que là où l'animal est entièrement soumis et déterminé, rappelez-vous ce que dit Luc Ferry ancien ministre français de l'éducation nationale sous Sarkozy et philosophe. Il dit, j'ouvre les guillemets, l'homme est par excellence indétermination et son humanitas réside dans sa liberté. Fin de citation. Et quand Luc Ferry dit, l'homme est par excellence indétermination son humanitas réside dans sa liberté. C'est une manière de montrer que là où le rapport de l'animal à la nature est un rapport d'adaptation et de soumission, le rapport de l'homme à la nature est un rapport de négation et de transformation. Donc mes amis, le petit de l'animal, il est déjà animal, on est d'accord Et là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme. Ah, il n'est pas homme, nous donne. Là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme. Hein? Dès le départ, le petit de l'a Le petit de l'homme, dès le départ, il est quoi alors Là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, il doit apprendre à devenir pas homme mais humain. Parce que donne Donc il doit apprendre à devenir humain. Où est-ce qu'il devient humain est-ce qu'il devient livré à sa solitude et aux passions et aux instincts Donc où est-ce que l'homme devient humain Comment le devient-il Le travail Qu'est-ce que la société a prévu pour nous humaniser Par l'éducation. Et qu'est-ce que l'éducation Qu'est-ce que l'éducation Hein L'assimilation, oui l'intériorisation de quoi Des normes et des règles de la vie collective. Parce que Emmanuel Kant nous dit clairement, j'ouvre les guillemets, de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué. Pourquoi de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué Je vous l'ai dit, parce que là où l'animalité est donnée, l'humanité, elle n'est pas donnée, elle se conquiert. Elle se conquiert par un double arrachement à la nature. Quelle nature La nature hors de nous, le milieu physique extérieur. Comment l'homme se libère de cette nature Mais par l'action transformatrice du travail. L'homme se libère de quelle nature La nature en nous, qui renvoie à nos instincts, à nos dispositions purement animales. Comment l'homme se libère de cette nature en lui Mais par la soumission aux normes et aux règles de la vie sociale. Quand un homme est éduqué, il devient maître de lui capable d'échapper à l'esclavage de ses instincts animaux. Vous vous rappelez ce que dit Emmanuel Kant Par l'éducation, on transforme. Par l'éducation, dit-il, on transforme l'animalité en humanité. Ce qui signifie que là où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'humanité. Quand l'animal vient au monde, il est parfait. Pourquoi il est parfait, achevé et complet parce qu'il a reçu tout l'équipage et tout l'équipement et tout l'outillage nécessaire à sa propre conservation. Quelles sont les expressions qu'emploient vos professeurs Quand l'homme vient au monde, là où l'animal dès le départ est parfait, achevé, l'homme, on dit qu'il est un animal nu. Ou bien quelle autre expression Que l'homme, il naît, mais il naît prématuré animal nu ou naître prématuré, c'est pour dire quoi Qu'au départ, l'homme n'a presque rien reçu de la nature, c'est que la nature aime. Comment l'homme se le donne-t-il Par la transformation de cette nature. Et le résultat de cette transformation est précisément ce qui s'appelle culture. Mais attention, mes amis, nature et culture ne se superposent pas. Dire quoi Entremêlés, imbriqués, de façon indissociable. C'est Claude Lévi-Strauss qui dit J'ouvre les guillemets. Il est impossible de dire où commence la nature et où s'arrête la culture. Encore moins de saisir les mécanismes de leur articulation. Et quand il dit, il est impossible de dire où commence la nature et où s'arrête la culture, ça veut dire quoi que chez l'homme, il n'y a rien qui soit purement naturel, rien qui soit purement culturel, mais que chaque acte posé par l'homme manifestera le double attribut du naturel et du culturel. Que l'homme marche, c'est naturel et culturel. Qu'il parle, c'est naturel et culturel. Enfin, qu'il marche, est-ce que c'est culturel Il hum? y a une part de culturel Ah non, si, il y a une part de culturel. Je me souviens que j'ai été à Saint-Louis il y a trois ou quatre jours et vers 18h au niveau du pont Feserbe, euh, quand j'ai vu certaines signards et certaines filles déambuler, j'ai compris que marcher n'était pas tout à fait naturel. C'est vrai que c'est naturel parce qu'on est né bipède avec deux pieds mais certaines façons de marcher que j'ai vues là-bas j'ai dit que jang, et donc à part de ce moment marcher n'est pas tout à fait naturel chez les garçons c'est naturel mais les filles savent de quoi je parle chez les filles ce n'est pas tout à fait naturel il y a toujours une part de culture maintenant dans l'étape suivante pas une pas une leçon c'est une partie de la culture. dans le cours sur le travail à la même question, qu'est-ce que l'homme Après avoir dit être bioculturel, vous avez dit simplement quoi Que l'homme est un animal travaillant. Et quand vous avez dit animal travaillant, vous avez montré la différence entre le travail humain et l'activité animale. Pourquoi vous n'avez pas parlé de travail animal Parce que nécessairement, le travail est subordonné à un projet ratio, rationnel. Dans le cours sur le langage, qu'est-ce que l'homme zone logicon, animal parlant Et vous avez montré également la différence entre le langage humain et la communication animale. L'homme parle, les animaux communiquent. Pourquoi Parce que le langage suppose la pensée. Si le langage était une simple production de son, les animaux parleraient. Mais le langage n'est pas une simple production de son, il est surtout une production de sens. Dans le cours sur les normes individuelles et sociétés, vous l'avez fait hmm? Qu'est-ce que l'homme Après avoir dit être bioculturel, animal travaillant, zone logicone animal parlant, selon la formule d'Aristote, dans le cours sur normes individu-société, qu'est-ce que l'homme Zone politicone animal politique. Mais lorsque Aristote définit l'homme comme un animal politique, c'est pour montrer quoi Que l'homme ne peut vivre que dans la société, qui est le cadre indispensable au développement de ses potentialités, mais également à son humanisation intégrale deux types de rapports entre individus et société. D'abord, un rapport de dépendance, on est d'accord Pourquoi dépendance Parce que vous le savez, pour l'essentiel, l'individu est seulement ce que la société a fait, a fait de lui. La société me conditionne, détermine mes manières de penser, de sentir, d'agir, la langue que je parle, ma façon de m'habiller, mon habitat, la, euh, la religion que je pratique. Bref, pour l'essentiel, Auguste Comte dit quoi tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle. Fin de citation. Et quand Auguste dit tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle, c'est une manière de montrer que l'individu ne peut se définir que dans sa coexistence originaire avec son semblable. Rapport de dépendance, mais souvent rapport de conflit. Et d'où vient le conflit Non seulement entre individus, mais entre l'individu et la société. Il découle, vous le savez très bien, de la contradiction qu'il peut y avoir entre d'une part les aspirations de l'individu et d'autre part la contrainte imposée mais par les normes sociales. Dans le cours suivant, conscience inconscient. À la question qu'est-ce que l'homme Vous avez donné deux réponses différentes. La première, qu'on trouve dans toute l'histoire des idées, elle consiste à répondre en disant que homme égale conscience. Et que par cette conscience, l'homme est entièrement maître de lui et totalement responsable de ses actes. Cette idée que l'homme se définit par la conscience et par la seule conscience, source de liberté et de maîtrise de soi, vous savez qu'elle va être détruite par le fondateur de la psychanalyse, découvreur de l'inconscient, et qui n'est autre que le médecin viennois autrichien Sigmund Sigmund Freud. Il est le premier à détruire ce primat de la conscience en montrant que oui, il y a de la conscience, mais est-ce que l'homme ne se définit que par cette seule conscience Il dit c'est faux. La conscience, dit-il, représente le dixième de la vie psychique et mentale de l'homme. Et là où la conscience n'est que le dixième, l'inconscient représente combien Vous dixième, il y a des littéraires. L'inconscient représente les neuf dixièmes de la vie mentale de l'homme. Et vous voyez vous-même qu'il est en train de montrer que pour l'essentiel, notre pleine lucidité est une illusion. Freud est en train de vous enseigner que votre responsabilité et votre liberté absolue est une chimère. Parce que dans la réalité, Freud vous enseigne quoi Que l'homme croit agir lui-même de façon volontaire, autonome, libre et consciente, il dit en réalité, il obéit, sans le savoir, à des processus psychiques échappant au contrôle de la conscience et qui lui sont dictés par l'inconscient. Une manière donc de dire que sans le savoir, l'homme, il est l'esclave L'homme, il est le jouet de ces forces obscures, souterraines, qui déterminent ses choix et ses actions. Donc Freud est en train de dire qu'en réalité, l'homme peut aimer, l'homme peut haïr, l'homme peut choisir, il peut décider dans tel sens ou dans tel autre, mais il dit les motivations profondes qui le poussent à aimer, à détester, à haïr, à choisir, à décider échappent très souvent au contrôle de la conscience et nous sont dictées par des manifestations qui relèvent directement de l'inconscient. Une façon pour Freud de vous enseigner quoi, mes amis Qu'en réalité, lorsque je dis j'ai décidé de faire telle chose, voilà les raisons pour lesquelles j'ai posé ça. Freud dit très souvent, c'est une illusion parce que souvent les motivations profondes de vos actions n'émanent pas de ce que vous croyez être votre conscience et de votre seule conscience. Dans un ouvrage qui s'appelle Psychopathologie de la vie quotidienne, Fred donne mille exemples. Je vais en prendre le plus saisissant parce que nous ne sommes pas encore. La qui n'est pas très loin derrière nous. Fred dit, si vous faites attention, nous avons une couleur de préférence. De Il dit, vous entrez dans un magasin, il peut y avoir un million de tissus de couleurs différentes. Mais beaucoup des mais il y a une couleur qui vraiment, comme un aimant, fait une attraction, mais un attrait irrésistible pour vous si je traduis dans le langage de nos jeunes filles actuelles vous l'entendez dire par exemple man zone ni may def ma ci préférentielle. »« ben jean bu surtout et que zone vraiment c'est ma couleur préférentielle man zone moo et que Freddy dit mais très souvent je moytul da ngay nax sa bop. il dit boo moytul do ci len pourquoi parce qu'il dit vous oubliez qu'il y a une mémoire des sons il y a une mémoire des odeurs mais il dit également il y a une mémoire des couleurs il dit c'est le souvenir lointain profond inconscient ou de la couleur des habits que maman avait l'habitude de porter quand vous étiez bébé ou de la couleur habituelle qu'elle vous faisait porter, vous en tant que bébé. Cette couleur-là, le jaune ou le vert, se loge dans votre inconscient. Ngadembo, am 15 ans, 16 ans, 17 ans, man vert, dane jaune, il dit, doit len ce n'est que le souvenir lointain et inconscient de la couleur de ses habits. Tu penses aimer de façon volontaire et consciente, mais c'est le souvenir lointain de cette couleur qui te lit au vert ou qui te lie au jaune. Vous avez compris L'autre exemple qu'il donne est le plus drôle. Il dit souvent, vous entendez, tu vas rentrer avec une femme, je n'aurai pas de femme. Parce que nos jeunes filles vont dire, nous on veut les hommes avec euh, des biceps euh, saillants, etc. Fred faut que elle est aussi maigre que mon doigt. Celle qui le dit. Il dit pourquoi Parce qu'il dit les maigres ont un désir inconscient et un complexe inconscient plutôt à l'égard de la maigreur de leur propre corps donc si elles sont attirées vers les hommes musclés et forts c'est pas que nous avons bëggal de nous, mais ce désir de compensation inconsciente de la maigreur de leur propre corps moi je les pousse vers les hommes musclés Moi je bëggal sen bob parce qu'inconsciemment, mais tu désires compenser ta propre maigreur c'est valable pour les hommes mais pas pour moi même les hommes maigres comme le DG même s'il n'est pas très maigre présenter subhanallah parce que souvent, c'est une baobab ambulante, comme vous les connaissez très bien. Et vous dites qu'il va mais c'est exactement la même raison. Et donc, vous comprenez que ce n'est jamais un choix libre, volontaire, conscient, mais les motivations profondes, encore une fois, euh, viennent de ces processus totalement inconscients. Ou bien, comme j'aime bien taquiner mes parents, conscience inconscient, on n'a pas compris. Je dis, c'est comme dans la maison des peuls. Bon, faut c'est pas le borom hein, qui est le maître de maison hein. attention on va dire Nénégalais. c'est la maîtresse de la maison Baba Galé, Tchaoulé, hein, il fait beaucoup de bruit mais vous comprenez bien qu'il y a un maître apparent un borom apparent c'est la conscience c'est Baba Galé. mais la force tranquille c'est Nénégalais. et Nénégalais, c'est l'incon ben, c'est l'inconscient vous l'avez bien compris mais hmm. ben oui on vous a dit en classe avec Paul Valéry, la conscience règne. Alors Baba Gale, il règne, mais il ne gouverne pas de qui gouverne en réalité. C'est ben, ce la maîtresse de maison. Et donc Baba, il promet l'enfer aux gosses, Mais quand il se réveille à la place des coups de poing et des gifles, vous comprenez c'est un il s'est passé quelque chose vers 3 heures du matin mais et donc vous comprenez qu'il y a un princesse prince du jour mais la maîtresse de la maison qui change les décisions c'est Nénégalais vous avez compris dans le cours suivant sur la liberté qu'est-ce que la liberté vous n'avez pas répondu parce que vous avez montré l'impossibilité à assigner une définition à la liberté. Parce que c'est un terme employé dans des contextes, j'allais dire, nombreux et même contradictoires. Hein. Liberté religieuse, qu'est-ce que ça veut dire Liberté politique, liberté culturelle, liberté civile. Bref, les nombreux emplois et contradictoires du mot font qu'il est impossible de le définir. Ce que vous avez vu en classe, ce ne sont pas des définitions, c'est des conceptions de la liberté. En bon littéraire, vous ne pouvez pas rater le mot célèbre de Paul Valéry. Son dépit face à l'impossibilité à définir la liberté. Vous vous en souvenez Que disait Paul Valéry de la liberté Un de ces détestables littéraire. Paul Valéry, il dit la liberté, un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui ont plus de valeur que de sens. Une manière de dire que chacun voudrait être libre, mais personne n'est capable de dire ce qu'est la liberté. Je disais souvent en taquinant certains d'entre vous me l'ont entendu que la liberté n'existe pas. Parce que même la phrase par laquelle je proclame ma liberté est une déclaration d'esclavage à une langue et à sa grammaire. Parce que même si je suis libre, j'ai été d'abord esclave de quoi d'une langue qui s'appelle le français. J'ai accordé, j'ai concordé. Donc j'ai dit, je suis libre. Donc j'ai été l'esclave d'une grammaire pour proclamer ma liberté. Mais dans tous les cas, vous avez vu grandement deux conceptions. La première qui dit, qui conçoit la liberté comme une absence de contrainte, vous la connaissez. Et qui dit clairement que si l'homme est libre, c'est parce qu'il y a en lui cette faculté qu'on appelle le libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre un pouvoir d'autodétermination. Ça veut dire quoi La capacité propre à l'homme à se gouverner de façon autonome, oui, selon sa seule volonté et sa conscience, mais surtout en l'absence de toute contrainte extérieure. Cette liberté absolue de l'homme, vous la trouvez non seulement chez les théoriciens du libre arbitre que Descartes, mais vous le savez, dans l'existentialisme, on est d'accord. Et surtout dans quel existentialisme Dans l'existentialisme athée. Par exemple, celui de Jean-Paul Sartre. Parce qu'il y a deux existentialismes. Un existentialisme religieux, Kierkegaard, Gabriel Marcel, Tarde, et un existentialisme athée qui semble s'originer de Heidegger jusqu'à Jean-Paul Sartre. Chez l'homme Sartre, chez Sartre plutôt, l'homme est libre de façon absolue, illimitée, excessive. Chez Sartre, on parle même de hyper-liberté, pour dire une liberté sans borne. Pourquoi Sartre est un athée, et je vous ai dit. Par conséquent, pour lui, l'homme n'est pas une créature ayant à obéir au commandement d'un créateur. Il dit dès le départ, l'homme vit dans le délaissement. Prenez délaissement au sens le plus terre à terre. Être délaissé, c'est être abandonné. Une manière de dire que dès le départ, l'homme est orphelin de Dieu et en tant que tel, il devient à lui-même son propre Dieu et doit porter sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. Sartre dit, j'ouvre les guillemets, si l'homme n'est pas définissable, c'est parce qu'au départ, l'homme n'est rien. Il dit l'homme ne sera que ensuite et il ne sera que ce qu'il a lui-même choisi d'être. Ce qui signifie, comme il dit, que l'homme doit inventer l'homme. L'homme est son propre projet. Mille façons de dire que nous sommes condamnés à être libres. Condamnés parce que n'ayant pas choisi de venir au monde. Cependant libres parce qu'une fois là, l'homme est l'architecte de son existence. Parce que chez lui et chez lui seulement, l'existence précède l'essence. La deuxième conception, elle vient, entre guillemets, mettre un peu d'eau dans le bissap en disant oui, l'homme peut certes revendiquer une marge de liberté, mais peut-elle être absolue, illimitée Ils disent non. Pourquoi la liberté de l'homme ne peut jamais être illimitée Mais parce que qu'il le veuille ou non, il y a des influences, il y a des contraintes internes, externes, des déterminismes qui font que sa liberté, elle est restreinte, bornée, limitée, mais jamais absolue. Nous sommes chez qui Spinoza Spinoza, écoutez ce qu'il dit. Il dit la liberté de l'homme est une illusion. Les hommes ne se croient libres, mais que parce qu'ils sont ignorants des motivations réelles de leurs actions, dit Spinoza. Qu'est-ce que Spinoza ajoute Seul Dieu est libre. Pourquoi seul Dieu est libre Parce que Dieu est une cause incausée, Dieu est une nature naturante. Là où Dieu est une cause incausée, une nature naturelle. L'homme, c'est une cause causée, une nature naturée. Et en tant que l'homme est une cause causée, une nature naturée dépendant de la cause incausée et de la nature naturante qui est Dieu, seul Dieu peut être libre. L'homme ne peut revendiquer absolument aucune forme de liberté. Maintenant, dans quel domaine se manifeste le mieux cette liberté de l'homme Dans le domaine de la création artistique. Pourquoi Parce que vous le savez, seul l'homme produit des œuvres d'art. L'art est spécifiquement humain. l'animal ne produit que sous la contrainte du besoin biologique. Le nid de l'oiseau peut être très beau. La ruche de l'abeille peut être très belle. Sont-elles des œuvres d'art que non Parce que ni l'abeille ni l'oiseau n'avaient pour projet de produire du beau, mais visaient à satisfaire leurs besoins de conservation et de reproduction. Donc l'animal ne produit que dans un dessin utilitaire. Alors que dans l'art, l'homme produit, mais de façon désintéressée. Parce que, principalement, l'art vise le beau. Et c'est pourquoi, là où dans le travail proprement dit, l'homme est soumis à la nécessité vitale donc, dans le travail, proprement dit, l'homme produit dans un but utilitaire, alors que dans l'activité artistique, il ne produit qu'à des fins de contemplation et dans une finalité purement esthétique et désintéressée. Mais pourquoi avons-nous besoin de faire des œuvres d'art Pourquoi il n'y a aucune civilisation qui n'est produit des œuvres d'art qu'elle a léguées à la postérité comme empreinte de son passage Réponse, si l'art est omniprésent dans le vécu de l'homme, mais c'est parce que l'art est ce qui aide l'homme à rendre le monde habitable. L'art est ce qui nous aide à supporter le poids, le fardeau de la vie. Parce que vous le savez, Très souvent, vivre, c'est souffrir, c'est être malade, c'est être pauvre, dans l'inquiétude, dans le désespoir. Et donc, face à ces tourments de l'existence, l'art est un moyen par lequel l'on peut supporter le poids de l'existence et respirer. Rappelez-vous l'historien de l'art René Hugues. L'art est cet oxygène irremplaçable qui nous empêche de mourir d'asphyxie. Fin de citation. Et quand il dit René Hugues, l'art est cet oxygène irremplaçable qui nous empêche de mourir d'asphyxie, vous l'avez compris. L'art est la respiration de l'humaine condition. Rappelez-vous Arthur Schopenhauer, si la vie n'est pas belle, les images de la vie sont belles. Et les images de la vie, c'est celles qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Une manière pour Schopenhauer de vous enseigner que si, je ne sais pas moi, une bête féroce, un serpent, entrait parmi nous, mais notre rencontre, elle est terminée. Parce que comme dit le chanteur de chez nous, et le serpent me fait peur parce que me faisant penser à la mort. Mais qu'est-ce que Schopenhauer enseigne C'est que le même serpent, lorsqu'il est reproduit sur une fresque, une toile, je ne sais pas un tableau de peinture, le serpent peut être tellement beau qu'on a envie de l'embrasser et de le caresser. Une manière pour Schopenhauer de vous montrer que vouloir embrasser et caresser un serpent n'est pas possible dans la vie réelle, mais oui, par la magie de l'art, cela est possible. C'est pourquoi, même si la vie n'est pas belle, les images de la vie, elles sont belles. Quel rapport l'art entretient-il avec la réalité Deux types de rapports. En principe, vous n'aviez même pas besoin de la classe de philosophie. Les rapports entre l'art et la réalité, c'est réglé dans vos courants littéraires. N'est-ce pas, mes amis Il y a des courants littéraires dans lesquels on vous dit quel est le projet. C'est de d'imiter, de reproduire, hein, de se faire l'écho des contradictions et des préoccupations de son milieu, de son époque. On est dans quel courant littéraire, mes amis dans quel courant littéraire où le projet est de reproduire de se faire l'écho de refléter fidèlement hein? on est dans le réalisme ou bien dans le nature dans le naturalisme je me rappelle vaguement de Stendhal le roman est comme Stendhal le roman est comme un miroir que l'on promène le long d'un chemin vous avez cette théorie de l'art comme imitation en philosophie, chez des auteurs tels que Platon, Aristote, qui disent tous que l'art doit relever de la mimésis, autrement dit, de la reproduction de ce qui est de l'ordre du sensible ou de ce qui est en tout cas de l'ordre du déjà là. Vous avez d'autres courants littéraires dans lesquels on vous dit quoi L'artiste ne doit pas reproduire, il ne doit pas imiter, mais pour ainsi dire, il devrait enfanter d'un autre monde, car l'artiste véritable est celui, mais qui nous emporte sur les ailes de son imagination. On est dans quel courant littéraire, mes amis Dans lequel l'artiste ne reproduit pas, mais il crée un monde à lui. Hein hein Des courants littéraires dans lesquels l'artiste, l'écrivain ne reproduit pas, il n'imite pas, mais il accouche d'un monde nouveau. J'ai dit, il nous transporte sur les ailes de son imagination. Mais on est dans le Parnasse, mais on est dans le surréalisme, mais on est dans le symbolisme. Yen, littéraire, oui, d'accord. Vous êtes tout aussi littéraire que les autres. Vous avez lu Baudelaire Quel est le poème qui symbolise le poète lui-même Vous connaissez le poème de l'albatros Hein qui commence Vaste oiseau des mers, que ses ailes de géant empêchent de voler. Oui, l'albatros, même DG s'en souvient. Capturé par l'équipage, il éprouve de l'ennui. Il dit, parce que l'albatros est le prince des nuées. L'albatros symbolise le poète. Il dit, quand il est dans le bateau, il éprouve de l'ennui. Ça veut dire que le poète, ici, ce n'est pas sa véritable demeure. Il dit quelle est la demeure véritable de l'oiseau de l'albatros, le prince des nuées. Mais ça veut dire que le monde véritable du poète, comme de l'oiseau, mais c'est le monde des paradis artificiels engendrés par l'imagination du poète. Vous vous rappelez le poème de l'invitation au voyage hmm? Mon frère, ma soeur, allons là-bas, au pays des ciels mouillés et des soleils brûlés, là où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté. Ce pays-là où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté, ce n'est pas notre pays réel. Mais encore une fois, mais c'est le pays engendré par l'imagination fertile du poète. En philosophie, vous avez ça avec Hegel, vous l'avez avec Bergson et tant d'autres auteurs. Hegel est l'un des premiers à dire il ne sert à rien d'imiter la nature. Parce que de toute façon, entre cet arbre là-bas et la reproduction que j'en fais sur un tableau, les résultats seront inférieurs au modèle naturel. Et il dit de toute façon, le beau artistique, madame le beau créé par l'homme, est toujours supérieur au beau naturel. Parce que le beau artistique est une œuvre de l'esprit. Et de la même manière que l'esprit est supérieur à la matière, le beau créé par l'homme l'emporte infiniment, mais sur le beau déjà inscrit comme tel dans la nature. Hegel dit l'artiste véritable ne doit pas imiter. Il n'y a qu'une question à laquelle il doit chercher à répondre laquelle Que puis-je faire pour devenir immortel Et il répondra à l'artiste véritable en disant, en reproduisant non pas des choses qui existent déjà, mais en créant ce qu'il appelle des chefs-d'œuvre, des œuvres originales, inédites, expression de mon génie et de ma créativité. En ce moment, je remporte, moi, artiste, une victoire sur la mort. Parce que éternellement, par ces chefs-d'œuvre, je survis dans la mémoire et dans la conscience des hommes. Hegel finit par dire, j'ouvre les guillemets, l'art doit donc avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà, imitation ne pouvant donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Fin de citation. La même idée que l'art doit relever de la création chez Bergson. Qu'est-ce qu'un artiste Réponse de Bergson, j'ouvre les guillemets. C'est un homme qui voit mieux que les autres. Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit l'artiste est un homme qui voit mieux que les autres c'est une manière de montrer que vous et moi, nous regardons sans voir. Pourquoi nous regardons sans voir Parce que les objets que nous regardons, entre nous et eux, il y a le voile des mots du langage et des conventions. Il y a le voile de l'utilité pratique de l'objet que je regarde. Faisant que je regarde cette bouteille tous les jours, mais il y a longtemps que j'ai cessé de la voir parce que ne faisant plus attention à ces détails. Or, que fait l'artiste J'ai envie de dire tel l'aigle au regard perçant. Il va au-delà des apparences pour découvrir le sens profond de la réalité. C'est la parenté que vous pouvez établir entre la philosophie et l'art. Tous les deux relèvent du dévoilement. De la même manière qu'on vous a dit au début de l'année, le philosophe va au-delà des idées reçues des croyances pour découvrir le sens. L'artiste également. Il déchire le voile qui s'interpose entre lui et la réalité pour regarder la réalité nue et sans voile, comme dit Bergson. Bergson, il dit, l'artiste est un démurge, ça veut dire un demi-dieu. En tant que tel, il rivalise avec Dieu dans l'activité de création. Il dit, j'ouvre les guillemets, l'artiste véritable ne doit pas avoir la modeste ambition de reproduire ce monde vulgaire que nous appelons le réel. Non. Il doit avoir la prétention de lui substituer un monde autre. Et quel est le monde autre dont parle Bergson C'est le monde intérieur de l'artiste. J'ai envie de dire le monde qu'il porte dans sa tête, le monde qu'il porte dans son cœur, celui de ses idées, de ses pensées, mais de ses émotions et de ses sentiments. Donc l'art est un langage par lequel l'artiste exprime et extériorise ce qu'il y a au plus profond de lui. Il rend visible l'invisible. Il éclaire la part nocturne du monde, comme dirait André Malraux. C'est pourquoi certains vous disent, écoutez, l'art consacre quoi mais la victoire du cœur sur la raison. Au sens où ce que l'imagination peut engendrer, la raison est incapable d'y aller. Mais j'aimerais vous signaler, mes amis, écoutez-moi bien, que cette distinction entre un art qui releverait de l'imitation et un art qui relevait de la création est une distinction impertinente très souvent. Il n'y a pas d'imitation pure, il n'y a pas de création pure. Quand j'imite, je crée, et quand je crée, j'imite. Il y a de l'imitation dans la création, comme il y a de la création dans l'imitation. Pourquoi y a-t-il de l'imitation dans la création Parce que je ne crée jamais à partir de rien. C'est le réel qui est la source de mon imagination et de ma création. Seul en Dieu, on crée à partir de rien, ex nihilo. L'homme, il crée, mais en s'appuyant sur le réel. L'imagination emporte ses matériaux au réel. Et donc, dans la création, il y a une part d'imitation. Dans l'imitation, il y a de la création. Parce qu'une imitation n'est jamais fidèle. Quand j'imite en tant qu'artiste, je retravaille ce que j'imite. Et en le travaillant, je lui imprime les marques de ma sensibilité artistique. Au point que le produit final, il est infidèle au modèle originel. Rappelez-vous Albert Camus dans le discours de Suède. L'art n'est ni refus total, ni consentement total à ce qui est. Il est en même temps refus et consentement. Et il montre que l'artiste est dans cette ambiguïté il ne peut pas totalement se départir du réel, mais il ne peut pas se contenter de reproduire entièrement ce même réel. Mais comme je disais, dans l'art, c'est le triomphe du cœur. Dans l'art, c'est la victoire de l'imagination sur la raison. Dans la philosophie, si je dois retrouver notre point de départ, on dira, si on est en tout cas chez Platon, c'est la victoire de l'âme sur le corps. Vous le savez très bien. Parce que Platon nous enseigne très clairement que si l'homme est âme et corps, c'est par notre âme que nous pensons. Et cette âme, tant que je vis, elle est logée dans un corps. Et donc, euh, philosopher, c'est tuer le corps pour libérer l'âme de la prison du corps. Vous vous rappelez de Socrate, mes amis Vous avez l'apologie au programme. Vous avez commencé à le lire quand même. Hmm? Qu'est-ce que dit Socrate et qu'est-ce qu'il vous enseigne de façon très belle Est-il mort de mort naturelle il a été condamné à boire quel poison Hein La ciguë. Et rappelez-vous ce qui est intéressant et par laquelle nous allons terminer. Lorsque Socrate avalait les dernières gouttes de ce poison, vous vous souvenez, nous du Platon, mais qu'il avait le sourire aux lèvres. Et son visage était serein, calme de façon extraordinaire. Sa femme, qui s'appelle Zantip, la femme de Socrate, Xanthippe, X-A-N-T-H, I-D-P-E, elle était là à verser des toutes les larmes de son corps. Ses amis étaient là, Alcibiade, Criton, Phédon et tous les autres lui disant Mais Socrate Grial, accepte qu'on paye la caution et qu'on ne te condamne pas à mort et que tu sois libre. Socrate leur répondit Je préfère mourir mille fois, mais plutôt que de vivre une seule fois sans philosopher. Et les gens, quand ils s'étonnaient du fait que Socrate avait le sourire aux lèvres, il leur disait Je vous comprends parfaitement. Vous ne serez pas capable monsieur, monsieur et mademoiselle, oh, oh, monsieur, arrêtez ce que vous distribuez, vous allez le distraire, on va terminer et vous allez faire euh, votre distribution. Monsieur, avec l'eau, c'est la même chose, s'il vous plaît. J'arrête tout de suite et après vous allez faire ça. Sinon, vous nous perturbez. J'ai besoin de leur corps, de leurs yeux, de leur esprit et de tout. Et donc Socrate, il leur dit, je vous comprends à l'instant de la mort, vous n'aurez pas la force de sourire comme moi. Pourquoi Parce que vous, malgré vos vous vos de vos actes de dévotion, mais vous avez peur de la mort. Et pourquoi vous avez peur de la mort Parce que vous êtes persuadé que la mort est une longue nuit noire et que la mort est la fin de toutes choses. Moi, Socrate, je ne peux pas avoir peur de la mort parce qu'encore une fois, contrairement à vous qui croyez que la mort est la fin de toutes choses, moi, Socrate, il y a longtemps que j'ai compris que la mort n'est pas la fin de toutes choses, elle n'est que la séparation de l'âme et du corps. Socrate de leur dire ce que vous allez mettre dans ce tombeau, mais c'est mon corps. À peine vous l'aurez enfoui que mon âme va s'en échapper pour retourner d'où elle vient. Socrate leur dit, mais véritablement, vous n'êtes pas intelligent. Parce que si vous étiez intelligent, vous aurez compris deux choses. La première chose, c'est que toute ma vie n'a été qu'une longue et lente préparation de cet instant par lequel définitivement l'âme se libère de la prison du corps. Il dit, vous n'êtes pas intelligent également. Pourquoi Parce que si vous étiez intelligent, vous aurez compris il y a longtemps qu'il ne sert à rien de me tuer parce que vous tuez un Socrate. Mais qu'est-ce que vous oubliez C'est que j'ai semé dans la conscience des dizaines, des centaines et des milliers d'Athéniens les graines de la philosophie. Donc vous tuez aujourd'hui ici un Socrate, dans deux ans, dix ans, des siècles, des Socrates vont germer un peu partout dans le monde, au point que moi, Socrate, il ne sert à rien de me tuer parce que moi, Socrate, je suis devenu immortel. Et en tant que je suis devenu immortel, comme dira plus tard le poète, Socrate pourrait dire, ma mort est une défaite de la mort et une victoire de la vie. Moi, Socrate, j'ai échappé définitivement à la mort et je suis devenu immortel. Sans être Socrate, je pense modestement avoir semé quelques petites graines de philosophie et qui vous permettront, comme nous avons dit jeudi prochain, d'être excellent, d'avoir 15, 16, 17 et 18. Et donc, pour qu'ensemble, on revienne célébrer véritablement votre victoire. Merci à tout le monde de nous avoir prêté euh, de votre attention. Maintenant, euh, je ne sais pas euh, si ma collègue, ma très chère collègue, Madame Lee, voudrait ajouter quelque chose, auquel cas on lui prêterait la parole, hein, ou si elle n'en éprouve pas le besoin, d'accord. Donc, mais parfaitement, tu as raison. D'accord. Donc, je vais remettre la parole à M. K. Hein, euh, voilà, M. K, vous avez la parole, si éventuellement il y a quelqu'un qui voudrait intervenir. Merci donc, euh, M. Diouf. Euh, merci donc de l'exposer. Donc, je crois que Madame Lee, euh, sinon, nous allons prendre. Il va prendre une pause. Donc, on arrête. Malheureusement, j'aurais voulu passer toute la journée, mais déjà, je sais très bien dans quelles conditions je suis venu. Euh, tous mes, euh, mes élèves m'attendent parce que le dernier jour où je les verrai, parce que l'examen c'est jeudi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Tous mes cours du matin, je les ai décalés, les amenés l'après-midi pour pouvoir être là non seulement par fraternité et amitié pour Cissé, mais pour ne pas décevoir un peu l'attente un hein, de mes enfants de Kébemer. Et donc, c'est pour ne pas les décevoir que je fais le sacrifice nécessaire pour être là. Hein. Mais euh, voilà. Donc, je euh, j'ai dit à DG, c'est pourquoi je dis il faut qu'on commence à 9h et qu'on termine relativement tôt, que je puisse rentrer et dire au revoir quand même à mes élèves que j'ai abandonné depuis un certain temps, en train de faire le tour du Sénégal. Et vous comprenez, vous êtes d'accord que ça va être très grave s'ils ne me voient pas au moins une dernière fois euh, pour les rassurer en direction de l'examen. Donc c'est pourquoi je n'ai que 10 minutes au plus à et demi, avec votre permission bien sûr, euh, ayant fait le tour du programme et de toutes les questions. Euh, de m'accompagner de vos prières pour que je puisse rentrer tranquillement et que nous revenions ici l'année prochaine, mais eux accompagnés de leurs frères et de sœurs, parce que tout le monde ici aura réussi et nous allons fêter cette victoire-là. Je crois que c'est ça. Merci. Sinon, euh, Sinon nous allons prendre euh, Monsieur Diouf, si vous le permettez, quelques questions. Oui. Donc, M. euh, euh va prendre une liste. Les élèves qui, ont des questions peuvent s'inscrire euh, sur la liste qui est derrière. Hein? Juste, euh, nous allons prendre cinq élèves. Oui. Ou bien nous allons prendre directement un élève en attendant Vous levez la main. Ceux qui ont des questions, vous levez la main. une question à poser, vous venez devant. Euh, ou bien vous, le, vous lui remettez le, micro. Khalidou, allez-y, oui. Bonjour monsieur, pouvez-nous dire quel est le rapport entre l'État et liberté Oui, rapport entre État et liberté, vous avez deux grandes réponses. La première, elle dit que le but de l'État, c'est la liberté. Vous la trouvez, cette réponse-là, euh, chez Spinoza, chez Hegel, bref, chez tous les théoriciens du contrat et évidemment chez Jean-Jacques Rousseau. Mais vous savez, Rousseau dit clairement qu'il constate une contradiction dans la condition humaine. Laquelle C'est que si au départ l'homme était libre, aujourd'hui dans les états réels, l'homme a perdu sa liberté. Vous connaissez la célèbre phrase L'homme est né libre, mais il est partout dans les fers. Et Rousseau dit à partir de ce moment, il s'agit de concevoir un type d'État dans lequel l'homme puisse retrouver sa liberté originelle. Et chez Rousseau, quel est l'État qui va rendre à l'homme sa liberté C'est l'État démocratique engendré justement par le contrat social. Mais rappelez-vous à quelles conditions Rousseau dit le pouvoir du prince, il lui vient de tout le monde. Il dit volonté générale. Et quel est le rôle du prince C'est veiller à la bonne application des lois. Il dit le prince est seulement l'organe de la loi. Mais il s'agit de quelle loi non pas des lois comme dans nos républiques, votées par des assemblées souvent entièrement acquises à la cause de celui qui gouverne. Non. Chez Rousseau, le citoyen, les lois auxquelles il obéit sont des lois de sa propre raison. Et en tant que tel, quand il obéit au prince, il n'obéit pas à sa personne, mais il obéit aux lois. Et les lois auxquelles il obéit, c'est des lois à l'élaboration desquelles il a lui-même pleinement participé. En sorte qu'en obéissant à ses lois, c'est comme s'il obéit à lui-même. Et quand il obéit à lui-même, il reste entièrement libre. Vous connaissez l'affirmation célèbre, l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Maintenant, l'originalité de Rousseau, c'est de montrer quoi Qu'il n'y a pas de contradiction entre être libre et être soumis aux lois. Parce que généralement, on a le sentiment que quand j'obéis, je ne suis pas libre. Rousseau dit c'est le contraire. C'est là où il n'y a pas d'obéissance qu'il n'y a pas de liberté. Parce que Rousseau dit, là où je n'obéis à aucune loi, je me crois libre, mais je suis un libertin. Un libertin, moi, qui n'en Il dit le libertin, il est dans le libertinage, et le libertinage, il est liberticide, il tue la liberté. Donc la loi n'est pas ce qui m'empêche d'être libre. Elle est le fondement, elle est la condition de possibilité de toute véritable liberté. Chez Thomas Hobbes, l'État ne vise pas la liberté, mais l'État vise la paix et la sécurité. Hobbes et Rousseau ont deux conceptions différentes de l'homme, ça donne deux régimes politiques différents. Rousseau, c'est un optimiste qui dit par nature l'homme est bon, par nature l'homme est raisonnable. Le type de régime qui lui convient, c'est la démocratie. Hobbes dit, Rousseau, vous n'avez rien compris. Hobbes est un pessimiste pour qui par nature, l'homme n'est ni bon ni raisonnable, mais vous le savez, méchant, violent, cruel, égoïste. Quel régime lui convient Non pas la démocratie, mais l'absolutisme. Un régime autoritaire, parce que c'est à cette condition que les hommes vont renoncer à leur méchanceté, à leur violence, pour rendre possible non pas la liberté, mais la paix et la sécurité. L'autre conception, elle dit, pour ce qui concerne les États historiques, l'homme n'a jamais bénéficié de liberté. Je fais allusion à Max et à Engels, qui montrent que l'État a été toujours au service exclusif des intérêts de la classe dominante. Ne l'oubliez pas. Pour Max et Engels, dans toutes les sociétés humaines, toujours des classes opposées. Riches, pauvres, les dominants, les dominés, les gouvernants, les gouvernés, les exploitants et les exploités. Donc l'État n'est qu'une continuation détournée de l'exploitation de l'homme par l'homme. Max Engels, ils disent quand est-ce que les hommes seront libres Lorsque l'État petit à petit va s'éteindre pour laisser la place à quoi À une société communiste dans laquelle partage équitable des biens et des richesses et comme il dit, dans laquelle l'administration des choses se substituera au gouvernement des hommes. L'autre critique, c'est celle de Bakounine, que vous connaissez bien, qui dit clairement, monsieur, c'est la dernière question, je suis obligé de partir. Bakounine qui dit clairement, que État et liberté sont absolument incompatibles. Que là où il y a État, pas de liberté. Et quand les hommes seront libres, c'est que de manière violente, l'État aura été rayé et effacé de la surface de la terre. Parce que pour Bakounine et pour les anarchistes, l'État est une escroquerie intellectuelle. Parce que laissé à nous-mêmes, nous sommes capables de nous autogouverner. Et en tant que tel, les hommes n'ont pas besoin de la machine de l'État. Parce que, disent-ils, dans l'État, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect par lequel on me fait croire que l'État est indispensable à mon éducation, à ma santé, à ma protection. Il dit c'est faux. Qu'est-ce que l'État Bureaucratie, administration, mais surtout ensemble de moyens de répression, police, armée, gendarmerie. Quelle est leur finalité Broyer l'individu et le priver définitivement de toute forme de liberté. Pourquoi dit-on que la liberté est un mot qui a fait tous les métiers Mais j'ai répondu en disant au départ, mais que c'est un mot employé dans des contextes nombreux et différents, justifiant que euh, Paul Valéry dise un de ces détestables mots. Hmm? L'art est-il décevant on ne peut pas appliquer à l'art la catégorie de la déception. L'art n'est ni là pour nous décevoir ou pour euh, nous encourager, mais l'art en principe, il est là pour émouvoir, il est là pour plaire. Dire de l'art qu'il vous déçoit, c'est appliquer à l'art des recettes et des règles morales. Comment vivre sans Dieu Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vis avec Dieu. Moi, je vis avec Dieu. Et et demande toujours la bénédiction de Seigne Bamba et demande la bénédiction de Cheikh Ibrafal. Mais je ne sais pas vraiment comment on peut vivre sans Dieu. Et donc, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon. Hmm? Euh, chers élèves, je vous demande de vous lever et d'applaudir encore une fois de plus M. Diouf. Merci, merci, merci. Donc, euh, je m'en vais remettre la parole au DG, donc, qui va placer le dernier mot. Euh, chers élèves, euh, je voudrais, avant donc euh, euh, de remercier mon ami et frère, le professeur Songuignouf, euh, remercier et saluer la présence de Madame Lee et de M. Manet. Nous sommes vraiment très honorés de votre présence et de votre participation à cette cérémonie de révision générale de la synthèse en philosophie. Je voudrais également euh, remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans l'organisation. Il y a des personnes invisibles qui sont derrière. Il y a des étudiants, Khalidou, Momodou Sissé, qui sont là, qui sont venus de Dakar pour vous accompagner et vous assister pendant cette période. Et je voudrais également qu'on les félicite en les... Il y a également l'équipe euh, féminine Nyanga Dia Fatma Miss Ndiaye avec euh, mes collaborateurs Pape Ndoy, Cheikh Diop, Youssou, mon ami et frère euh, Ibrahim qui est là, tous sont venus pour vous souhaiter plein succès. Je voudrais également que vous applaudissiez votre professeur Amodoka. Il m'a suggéré d'organiser cette révision en philosophie. Et non seulement j'ai accepté de le faire, parce que vous êtes des sœurs, vous êtes des frères, vous êtes des neveux, mais je lui ai promis que cette institution-là soit annuelle et que chaque année, qu'on fasse cette révision pour l'ensemble des... Et je sais que mon ami et frère Songé, je dois, je dois vous le féliciter. Et à ce niveau précis, je parlerai Wolof pour, que, pour, pour vous rendre la quintessence de nos discussions. Quand Amadouka Dafmawo, ni ma dafa bëggoon nu def révision philosophie à la seconde près man ko noo xaaral ma woo Songe ndax professeur Songe maak moom noo nekkoon université bokkoon pavillon ma woo ko à la minute près ça n'a même pas fait trois minutes li may wax nii mun ma Ousmane amoon naa programme mais yow lépp loo xam ne bëgg nga ko te mu jëm Kébémer dama la ci fekk jàppale ci te laajuma la dara ni benn condition rek la am benn condition la am pour ñëw Kébémer mooy nama ma élèves yi dimbali ñëw à l'heure loolu rek mooy condition mais xam naa ni su ma jëlee engagement ci Amadou Ka ni leen incha allah chaque année ndax yéen incha allah ñaan naa yàlla yéen ñëpp ngeen am bac ñeneen ñi ñëw chaque année ak le professeur Songé yàlla defal na fan yu gudd ak madame Ly yàlla def bàyyi ko fi ci jàmm ak salaam professeur Mané ak ñëpp ñu fi chaque année nous taxawal lii mu révision philosophique révision historique, am ñu sax ñu révision mathématique ñii ñu mën révision littéraire en tout cas nous jéem a xool nan lañ en tout cas je suis à vos côtés je suis pas je suis pas philosophe je ne suis pas philosophe et je sais que tous mes amis qui sont là vous nous avez séduits. Maintenant, je n'ai qu'un seul mot merci merci merci parce que euh, nous ku parce que li nga pour xale yi man nga defal li nga pour goné yi ak ñi fi Nous ñëpp kenn man nga defal ñaan ngeen dem ci examen le 29 ci jàmm ak salaam ngeen jàll ci jàmm ak salaam ñi nga xam ni am nañ ko yéen ak yaakaar ci njaboot gi yàlla matale ko maa ngi leen di sant bu baax ce soir à quinze heures professeur Sall dina ñëw def synthèse histoire et géographie bu ko defee ngeen ñëw teewe ko nu continuer liggéey bi maa ngi leen di sant leen gërëm wasalaam

déglu wéykat yi ngeen nga xam li muy wax jaay